qu'est-ce que tu lui réponds Tu es d'accord avec lui ou bien Ben, il a parfaitement raison. donc ça fait partie de tes qualités Peut-être oui. <laughs> Peut-être oui. Ok, vas-y, à part Fondé, il y, y a, quoi d'autre Fondé, à part Fondé Bon. Il a que Fondé Non, pas que Fondé. Oui, vas-y, à part Fondé, il y, y a, quoi d'autre Bon, je suis ambitieuse peut-être, je dirais. Oui. C'est ça. Fondée ambitieuse tout court. Tu n'es pas belle alors Je suis belle quand même. Ouais, mais vas-y, dis-nous que tu es belle. <laughs> Qu'est-ce que tu as peur de filles Voilà, il faut le dire. Je suis belle. J'ai de la forme. Ouais. Je, je, marche bien. Je parle bien. Je suis souriante. J'ai de beaux yeux. Rendez-vous. Vous êtes des Miss. Jalen Popo. Tagalen Popo. N'est-ce pas C'est un combat. Hein, c'est un match de football. Ok. Alors, euh, super. Euh, Grégoire Omnisport, bien sûr, à l'écoute de l'émission à 23h, bien sûr, à ne pas rater, bien sûr, euh, l'historique du Bénin, l'historique du Sénégal, rapidement, bien sûr, à partir de 23h, avant l'arrivée de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Ok, donc rapidement, il est belle, il a tout et tout. Neibinta, Neibinta, selon toi, tu penses faire partie des trois qui seront nominés ce samedi Dingabox, Miss ou le premier, deuxième de film, selon toi Oui, je pense bien. Tu penses, tu y crois, sérieusement, tu y crois. Parce qu'elles sont trop belles, hein. Toutes, ces Miss-là, les Khadija, les Loki, tout là. Elles sont méchantes, hein. Est-ce que tu penses pouvoir les résister Bien sûr, pourquoi pas. Sûr oui. Tu as les qualités Bien sûr. Hein, attention, hein. les Khadija là, elles sont, elles sont truquées. Elles vont pas te laisser faire. <laughs> toi aussi, tu vas pas les laisser faire Non, du tout. Ok, super. Et quel est ton artiste préféré, toi hmm, Samba Posi. Samba Posi. Hein, quand moi, ce parce que la femme chère, Marie, comment est sa Cheikh C'est qui tombé d'amour Il s'appelle Cheikh ou bien Non. Tombé d'amour s'appelle comment Ou bien tu en as plusieurs Peut-être. Peut-être Les garçons, vous avez entendu Elle n'ose même pas dire le nom de son bébé d'amour. Ça se voit qu'elle en a deux ou trois. Ok, comme ça, qu'elle de mère Oui. Amour Yakhalate. D'accord. On a le pib, bon Yakhal. <laughs> ok, super. Alors,

Merci beaucoup. Alors, mademoiselle, tu vas nous donner ton numéro, bien sûr, ton numéro magique, rapidement. Nous, ton numéro magique pour euh, voter pour toi. Numéro 7. Numéro 7. Ah, ça, c'est le numéro de mon jumeau. Ok, et si jamais tu es président de la République du Sénégal, qu'est-ce que tu vas changer pour ton pays Tu es une la présidente. Dini Walawani. je dirais la scolarisation des filles peut-être dans certaines raisons reculées. oui. Aider les enfants et les femmes. Les enfants et les femmes. Oui. Ok, super. Donc, merci à toi. Et quelle est le son qui te fera plaisir Le samba Posi, tu l'aimes Oui, Ok, super. Merci à toi et on te souhaite une bonne chance. Merci. N'est-ce pas Ok, alors les auditeurs, la toute dernière, bien sûr, elles sont au nombre de 10, mais 5 sont venus représenter, bien sûr, euh, les différentes Miss. 5, oui. Oui, la sixième. Ok. Donc, Kiki, rapidement, euh, tu, vas, tu vas nous dire un petit bonsoir, oui. Euh, la cinquième va se présenter. Alors, je vous rappelle, je vais faire la petite présentation pour les auditeurs. Alors, elle, la cinquième, elle fait partie de la maison de King FM. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entendre Kiki de la King FM. Elle anime, bien sûr, chaque matin au niveau de King FM Dakar. Donc, j'ai été étonné en la voyant ici aujourd'hui. Et je la dis félicitations, hein, donc, euh, mademoiselle Kiki. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, euh, les jumeaux. Je suis contente d'être ici. <laughs> J'entends rien. Kiki, qui était à Saint-Louis aussi euh, le week-end passé avec euh, PNJ, faut le dire. Oui, et pour le boulot, faut le dire aussi. Pour le boulot, ah ok, on me préciser. Hein. Bien précisé. Ok, alors Kiki, euh, comment ça s'est passé ton week-end Tu as représenté King FM à Saint-Louis. quel a été ton rôle et comment tu as jugé Saint-Louis Alors, j'étais là-bas pour représenter la radio mais aussi j'étais là en tant que journaliste euh, pour euh, un peu voir comment ça s'est passé le festival qui s'est déroulé à Saint-Louis et aussi j'étais à peu près digital. Donc euh, j'animais un peu les pages Facebook, Instagram de King FM. Ok, à Dakar, tu as assisté beaucoup de concerts de PNG, mais là, c'était une première d'accompagner les PNG à Saint-Louis. Et comment tu as trouvé les, deux spectacles, le vendredi et le samedi bah, C'était magnifique, il y avait beaucoup de monde et puis c'était bien. Donc on s'est bien amusé pendant les concerts, même si on travaillait, on s'est amusé en même temps. Ok, euh, super. Alors, on va parler de ce qui nous amène aujourd'hui, euh, ce soir ici. Euh, en ordre, avant de, commencer, quel est ton rôle ici au niveau de la radio Qu'est-ce que vous faites exactement Je suis journaliste. Ok, et quelles sont vos heures Donc, Les heures à laquelle vous faites passer vos, les informations. Les informations. Je présente le flash à 7h30, à 8h30, 9h30 et 10h30. Ensuite, euh, je fais l'édition de 12h avec Serine Salousek. Ouais, donc tu es une femme matinale là, toi. Tu dois te réveiller à 5h du matin là. 4h du matin. Hein <laughs> Oh là là, et on t'a retenu comme ça là jusqu'à 23h. On est désolé, hein, Kiki. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, euh, super. Donc, merci encore une fois à toi. Alors, Kiki, comment tu as fait aujourd'hui pour euh, faire partie de ces, de ces, de ces jeunes filles euh, qui vont défiler ce, ce, samedi, Kiki Alors, ce sont les jumelles Maemota qui m'ont envoyé l'affiche et qui m'ont demandé de participer, même si j'étais un peu réticente. J'ai jamais fait un truc comme ça. Donc, mais après, je me suis dit pourquoi pas. Puis après, c'est venu comme ça. J'étais pas au casting pour des vrais. Mais euh, voilà, je suis arrivée ici. tu as euh, envoyé tes photos alors Oui, j'ai envoyé mes photos. Parce que je ne pouvais pas y Sylvain, il a, il a vu la forme, la coupe B. Sûrement, c'est ça qu'il a lui la coupe B. Parce que tu as une belle coupe B, il paraît. <laughs> Merci, mais je ne sais pas. <laughs> ok, donc rapidement, quelles ont été tes qualités pour toi, ou bien quelles sont tes qualités et, euh, que tu possèdes, que tu penses vraiment que ces qualités-là vont t'accompagner pour la réussite finale Je pense l'africanité et euh, j'essaie toujours de montrer euh, la femme noire que je suis. Et je suis fière de mes rondeurs, donc euh, je ne me cache pas du tout. Je ne suis pas complexée de par ma forme ni de par mon poids. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Parce que tu rondeur, moi, C'est quoi rondeur Rondeur. Ma forme. Ah, ok même de forme parce que man si si femme <laughs> défilé Mhm. défilé ko Wang Wang Wang Wang. <laughs> malade. Ok, super. Donc, euh, rapidement, ça sera pour samedi. Est-ce que le moral est, bon, Kiki Bah oui, c'est cool parce qu'ici, c'est une famille. On est euh, assez proches, donc euh, zéro stress. Mais assez proche, comment Vous n'avez vous avez pas passé la nuit ensemble deux ou trois jours Vous vous rencontrez seulement une heure, deux heures de temps et puis c'est fini On n'est pas dans vos délires là, les jumeaux <laughs> On n'est pas dans vos délires ok non je veux dire parce que souvent à élection Miss que ça soit Miss Labado et autres dans les à une semaine de la grande compétition les mhm. filles sont ensemble on choisit par exemple tel hôtel elles sont là-bas pour se préparer on vous donne des sujets voilà les sujets à quels vous allez répondre je parle dans ce domaine-là quoi. Ben non on vit pas ensemble on dort pas ensemble on est euh, chacune euh, dans son coin mais euh, quand même on essaye de garder de très bons rapports on se parle sur WhatsApp. Vous connaissez les 10 oui, on se connaît d'ici euh, seulement. à l'entente ou bien il y y bi jaayante affaire bi a fi am comme les jigéen ah. qui maman hein, numéro 9 dafa hein. non bien au contraire. Il <laughs> n'y a pas ça entre vous. non il n'y a pas ça ça va c'est naturel. ok c'est quoi ton numéro toi pour qu'on puisse voter pour toi. Bah moi je suis le numéro 6. Numéro 6 eh Attention, Kiki Numéro 6 À la fin, que je pour nous partager. Ah, sur la page Facebook de Miss and Mr. Made in Africa. Donc euh, c'est de là-bas qu'on va commencer les votes dès demain à partir de minuit. Donc j'appelle tout le monde à partager, à liker ma photo. Ok, euh, super. On te souhaite une bonne chance. Merci. Ok, quel est le son qui te fera plaisir Et si demain tu es présidente, qu'est-ce que tu vas changer dans ton beau pays Le son qui me fera plaisir, c'est Les Diwanji Wallou ». C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et euh, si j'étais présidente aujourd'hui, je pense que ce serait ce thème que je vais plus valoriser, à savoir le Wallou dans plusieurs sens. Euh, les viols que l'on fait sur euh, les jeunes femmes, bien les petites filles, euh, les talibés qui sont dans la rue et qu'on devrait vraiment wallo aussi, ces gens qui sont aussi en prison et qui ont besoin d'aide peut-être qui sont coupables et qui sont non coupables, ces gens qui sont à l'hôpital et qui n'ont pas de quoi se soigner. Donc euh, voilà, et ces jeunes filles aussi qui sont complexées de leur corps parce que je pense que ce concours aussi, c'est à peu près pour euh, un réveil. Ça donne la chance à tout le monde, les tailles fines, les, les, boubarabas, tout le monde, les clairs, les noirs, les, petites, les grandes. Sauf euh, les, filles qui, <laughs> qui éclaircissent leur peau. En Non, on ne prône pas ça. C'est un choix, certes, mais pas ça parce qu'on prône l'africanité. Quand on parle de l'Afrique, bah, c'est leur choix, mais euh, je préfère que nous gardions cet état naturel. Demain, si on est un milliardaire, vous ne le faire pas Je le fais. Donc jamais de nous qui Kiki Non, jamais. Tu n'aimes pas Je n'aime pas. Ok, merci Kiki. Merci Di euh, de l'offrir en son de Diwanji. Et puis juste après, accueillir la toute dernière qui vient d'arriver. Elle va nous dire où est-ce qu'elle était, bien sûr, pour venir en retard.

trop di dévoyance sa tafu ne ñu ngi laajte lu xew ne sin peace Dr Cheikh Anta Diop rest in peace jaamama dooñu ndee tiis rekk la ñu góob ku gestu gis nakar bi ñu yëndoo ku ñaba nga foog ni moo tane fekk moo gën a yées lay ñoo ki bis pour defar ruxi mes Au plaisir de Kiki, bien sûr. Mention spéciale à elle. Faudra voter. Hein. Alors, euh, sur ce, on va dire un bonsoir à la toute dernière, bien sûr. Euh, mademoiselle, bonsoir à vous. Bonsoir. C'est comment votre nom C'est Adama Faye. Adama, yow fan nga dëkk ba mun a suñu émission. Kër Mbaye Fall reste du monde. Adama Faye. ouais. fan nga dëkkee nga ne. Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall eh on te comprend toi on te comprend Adama. ah Mbaye Fall dafa sori de. billaay. ok Adama sa Fay Faye. ah Faye nga. waaw. Ah. soo saalitee ñoo lay si. Hmm? soo saalitee ñu ñoo lay simi ñun juufee ah bon. yeah d'accord amul problème waaw. Ok, donc Adama, tu as quel âge J'ai 26 ans. 26 ans, tu es prête pour le combat du samedi Oui. C'est sûr Oui, certain. Ok, donc Adama... Donc Adama, aujourd'hui, euh, comment tu as fait pour euh, participer, bien sûr, euh, à ce concours ce samedi À ah, ce concours, je l'ai participé par le bien d'un ami ok ben ami moo le ko wax dafa am concours bu am et tout. oui kaay ñoo oui. ok euh, tey gars yi ñoo ko déggandoo moom mu ngi tudd Adama bien sûr tey dafa au fii euh, beaucoup si 10 euh, miss yi war défilé Miss Afrique bien sûr donc tey Adama est-ce que y a am ami à di nga war a mun a am nam samedi. Ouais bien sûr je le pense bien. ok l'un moo nekkoon ce critère phare boo tax gars yi mun voter ba nga si 10 parce que bëri woon ngeen. Oui, mais c'était à cause de mes formes aussi. est ce que tout te plaît nous euh, euh, euh, <laughs> vas-y lève toi regarde. <laughs> yeah je suis un ko appelé. ok ok tu as vu J. <laughs> parce que moi je peux pas voir y' a Eva qui m'interdit de regarder quoi. ben, eh nous plainte quoi. Ouais, ouais, tu raison. ok, alors super. Hein. J, tu as compris? C'est bon. Moi, que Kiki, quoi appelé ok super en a biir nga ko ëppalee tuuti rek mais yéen a xaw a niru ok super donc félicitations euh, samedi euh, quelles sont tes trois qualités yi nga xamante ne tey moom nga foog ne eh, dina la mën a jox nam à part euh, fonde bi nga yor ah à part fonde bi ah. <laughs> non j'espère que ak démarche bu ma yor tamit ah non seulement da nga am fondé mais da nga yor démarche dafa am noy doxé tamit. mais bien sûr. gan bu tax gaay jënd ticket 20000 way gëna a way waaye xara ticket 20000 laay jënd pour gëna a miss. non VIP prestige da ngeen ko war jënd. ok. donc euh, yow à part sa fonde bi am nga démarche. démarche bu graw donc sa démarche bi dina bokk li nga xamante tay jury dinañ la mëna a mais bien sûr à part fonde beeg démarche bi lan nga ñu mëna may si yow. ah sourire baangi fi. Dans un joli sourire Ben, bien sûr. Oh là là, oh là là Les internautes, regardez le joli sourire de la Luva Ok, c'est super. Euh, sourire, euh, forme, démarche et quoi d'autre Le vote du public. Public B. Oui. Quand bëgg le public B votel la. Yo, numéro ñaata Numéro 2. Numéro 2 waaw. Un après 2 kese Si waouh. Y'a numéro 2 bi Maay numéro 2 qu'est-ce c'est ok kon tay ku dugg fan ngay mën a partager euh, fan la ñuy dugg pour mën a voter. Euh, da ngay dugg ci page Miss Mister Africa 2019 nga dugg sama numéro tapé Adama Faye voter ko. Adama Faye numéro 2. oui ok ñu ngi lay remercier encore une fois Adama Faye. Euh, tay soo nekkoon présidente Adama. Oh. ok soo nekkoon présidente non déjà ban son nga bëgg ñu may la. man son Wali Seck ok soo comme président de la république du Sénégal taille en tant que femme avec des rondelles et tout mun démarche lan ngay changer sa euh, la change de ma réew moi, bëgg naa ñu gën a kii mannequinat taille grande grande taille bi bëggoon que ñu def ko Sénégal parce que Sénégal ñu bëri dañoo teg ne mannequinat bi pour taayu taille fine quoi comme si euh, jigen yi nga xamantene yalla daf leen may chance ñu am rondel ceene taxaw ñom waruñ bok ci société milieu bobu quoi te tay ji bo demone États-Unis da nga fay fek ay grande taille yo xamne ne dañuy valoriser sen bop ah di def ay shooting yu bëri ñu leen di fay xaalis yu bëri mais fii Sénégal boo ko defee. ku si gis ñu am taat rek ñu ne del def sport wàññeekul wala waroo toll nii mais lan mooy loolu. te ñun africain yi ñun loolu lañ xam taay bu taay te góor ñi loolu la ñu bëggee sax de. Mm-hmm. dañuy naan taay bu sew bi taay bi mais taay bu ron taay bu taxawoon ci yow mii ah da ngay naan déedéet yow war nga cee xam dara xanaa. kon ceeb kon <laughs> <laughs> kon la. ah la. Ah, ah, ah, kon ceeb bu dijj bi moo ko yor quoi. ceeb bu dijj ko yor. ceeb bu sew bi yow kon yow pour yow samedi ceeb bu sew bi du ñu am dara. non ceeb bu sew bi mun nañ fee ne. Mhm. mais Sénégal africaine yi war nañoo xam ne ñun ñun taay taay bu rëy moo fi nekk. africaine yëpp boo xoolee boo globalisé yëpp nit ñi dañoo am yaram nest

ok c'est mon numéro de début. Quand nous déglu il wax euh, bonne chance. ok merci beaucoup pour samedi ok on va prendre la photo de famille avec les filles et puis juste après euh, prendre les garçons et accueillir la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff merci aux jeunes filles on vous demande de venir ici prendre la photo de famille. تنام أني سماياي على في مجد kisedaibi udeutakinesnankanisa palo, don't be a sadum I'm money. Euh, c'était au plaisir des divas Unabel ça dans le P&D Show. Euh, sans tarder, on va accueillir les monstres, les playboys, les gentleboys. Yeah, c'est clair. On vous rappelle qu'ils viennent d'arriver la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Tout à l'heure, bien sûr, après les Miss et les Monsters, on va accueillir la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff qui aussi un grand événement à préparer, bien sûr. C'est à ne pas rater, qui sera animé par les PNG. Alors, après avoir accueilli les Miss, maintenant les Monsters sont là, bien sûr. Et nañ les euh, parce que Gori tamit si lañ défile si défilé après 10 jigéen 10 goals. alors 10 goals, il y en a quelques qui sont là ils sont au nombre de 6 euh, il y en a 6 hein six jeunes garçons, bien sûr, qui vont représenter les 10. Euh, rapidement, on va leur passer les micros. Ils vont se présenter et puis nous dire euh, comment ils vont préparer l'événement du samedi. Euh, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous allez bien. Hein. qui sera le premier à me dire bonsoir Monsieur en lunettes, allez-y. Monsieur en lunettes, oui, allez-y. Bonsoir. Oui, c'est comment le nom, vous Pierre Mbaye. Peter Donc ça, c'est pas le hasard. Hein. Moi, je m'appelle Pierre et je passe le micro à Pierre. Ça, c'est mon homonyme. Ok. C'est Peter comment Peter Mbaye. Peter Mbaye. Ok, Peter Mbaye, tu habites où À Dalifort. Dalifort. Tu représentes le Sénégal Oui. Ok. Euh, alors, comment tu as fait pour, euh, pour qu'on puisse te sélectionner parmi les 10 euh, qui vont défiler samedi, Peter J'ai hmm, Je vais Je suis venu, je vais marcher. Tu es venu, tu as marché. mais Mais n'as pas défilé. Si. as marché. Marché, défilé. <laughs> <laughs> non Peter amul quoi ok Peter lan nga foog ne moo la may uh, chance nga bokk si diis yi. lunette yi ngay sol la wala. non même pas sama djem. Djem, c'est-à-dire parce que am na ñoo xam ne amuñu internet ah soo waxee sama jëmm c'est-à-dire. Euh, sama jëmm mooy ñi ma sélectionné genre dañoo gis ne yor naa profil bi et tout. da nga njool wala da nga gàtt. non dama njool da nga sew wala da nga pata. dama njool. Wa, da nga njool vas-y. décrire sa bopp quoi comme ça gars yi déglu xam naka nga mel. genre dama njool ba pare dama jantal xam nga xaw a féroce tu vois di dox di teen siggi aj dënn bi ci kaw porte une bombe tu vois quelque chose bu dëgër quoi ay jë dama ah. njool jantal poitrine bombée waaw di toj gis nga ni la man dama bëgg góor buy tàgg boppam ama mais mii si dañ ñëw xaw a yaru bon ça va maa ngi ñaan gagné ok donc c'est super hein donc Peter yow euh, lan nga foog ne tey euh, moom nga moom nga war a mun a def wala moom nga mm-hmm. am pour que yow ñu tànn la numéro 1 bi parce que sa morom góor yaa ngi fii ah. mais yow selon toi xam naa ne demoo pour doon 9e wala dixième. non non da nga dem pour bokk si 3 premières yi. lan nga foog ne moo la ko war a mën a may yow. Euh, li ma ko mën a may genre euh, quelque chose de spécial la yow nga utiliser sa bopp en fait xam ni genre ñi nga fi nekkal tam say morom góor la ñu mais genre. lépp lu ñuy liggéey yaa ngi koy liggéey de ton côté toi aussi donc xam nga ni genre li ngay daj ñoom est-ce que ñu ngi koy daj genre loolu quoi esprit boobu noonu genre parce que du défilé rek sa jëmm day compter xam nga sa sa corpulence day compter. parce que combat bo gis dafa am préparation est-ce que tey yow euh, comme euh, Sénégal su waree football ak benin euh, suba 16h xam nga day entraîné wu préparé wu ah. est-ce que yow da ngay tok ba samedi rek nga ñëw ne défilé wala da nga jënd sa yére teg na samedi est-ce que yow physiquement déjà da ngay dem root suuf da ngay entraîner da ngay dem salle musculation wala ça se passe comment quoi yéen mannequin wala wala gi ñi ñuy défilé uh-huh. wa dañuy dem suuf ah, di di entraîner ah, man mom duma ma wëñ quoi baxul ci man ok kon naka ngay def pour ceene kon. waaw damay dem suuf say tout xam nga am naa jëmm ba pare donc du métti quoi. foofu ngay appuyer. da ngay appuyer avant tamit. waaw waaw tu vois. ok alors euh, tey est-ce que euh, si seen groupe bi seen diis yi am na ku sew. ku sew ku sew. ah si diis yi. en tout cas seetlu ma ko de. seetlu woo ko kon ñëpp si diis góor yëpp ñëpp si ceene ñëpp ci ceene waaw waaw kon qualité qualité bi lolou daf ci bokk quoi il faut nga ceene pour bokk si mannequin d'ici waaw fo nga fo nga li quoi fo nga am jëmm mom motax moni mu ok alors euh, tay nga am jëmm nga ne da nga am jëmm da nga am tolé et tout euh, moo tax tey ñu ki mais est-ce que côté démarche bi mun nga démarche waaw waaw démarche depuis ñun ci lañ nekkoon depuis chaque dimanche yooyu retrouvailles et tout pour xam nga améliorer suñ démarche la et tout

Euh, nga xool ma wala nga xol keneen ak keneen fi mu dox yow genre di nga ne sax yow kooku wax dina doxam kon quoi en fait mais nag boo ñëwee ci monde monde ba pare nga bëgg yow genre di def comme jigéen luñ la wax nga ah. en tout cas man loolu laa mais am na saltel der bi ngeen quoi am na saltel di sol ay yëre yoo xamante ne loolu di dox. exactement ay góor lañ. xam nga loolu wax mooy am na parce que ci lépp loo nekk ah,

numéro 3. lan ngay ñaax euh, auditeurs yi déglu tay euh, pour euh, pour Wow, yi. waaw di leen ñaan ñu dugg ci ci page Facebook Made Miss and Mr Made in Africa ñu voter partager affaire yi xam nga que le meilleur gagne quoi en tout cas on est en famille hein, parce que xamante nañu ba pare tout donc compétition le mais après du fi yam quoi donc. est-ce que am na des difficultés yi ngeen rencontré ou pas vous avez rencontré des difficultés ou pas non difficulté en, tout cas de mon côté rencontrer moi ben difficulté quand vous êtes à l'aise ça se passe bien Qui? en tout cas ça se passe bien ok super donc nous les remercier merci beaucoup merci encore une fois mon frère allez rapidement on est à quelques minutes de la fin de la première partie après le numéro 1 bien sûr euh, notre ami après on va vous donner un son collectif hein. y a koy Ben, son collectif parce que one by one on va perdre beaucoup de temps alors juste après Peter on va passer le micro oui l'autre le monsieur en chemise allez-y oui mm-hmm. Moi, je me présente, je suis Alex, Alex Ngema, Je, suis gabonais en fait. Alex le Gabonais Comment il va, Alex Ouais, je me porte super bien. Est-ce que le moral est bon, Alex Toujours. Il est bon Ouais, grave. Donc, on est confiant Toujours. Ok, il dit qu'il va remporter le, trophée. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec Peter Il est confiant de lui, il est sûr de lui, il s'entraîne à la plage, il est beau, il est costaud, les femmes rêvent d'avoir un mec comme lui. Est-ce que, est -ce que tu partages l'opinion de notre ami Peter Bon, déjà, Peter, c'est un frère. S'il est très confiant, ça me fait plaisir. Oui. Maintenant, s'il le gagne, c'est un concours, donc il y aura une petite fight, Quoi. <laughs> ok, c'est super. Alex, euh, quelles sont les qualités d'Alex pour qu'aujourd'hui je puisse avoir l'envie de rentrer dans ce site et puis de voter pour toi, de partager pour toi Déjà, dans le groupe, c'est moi le petit poulain. Donc je suis un peu le fou. Voilà, j'apporte tout le temps la bonne humeur. Quand je vois une personne un peu triste et tout, je viens, je m'approche, j'essaie de faire rire la personne. quoi. Et je suis une personne très positive j'ai très confiance en moi, sans minimiser les autres, bien sûr. Ok. Alors, euh, côté critères, euh, vous, êtes, vous êtes comment Parce qu'il s'est décrit lui-même, il dit qu'il est lancé, il est de teint clair, de teint ceci, ceci, cela. Alors, toi, vas-y, les auditeurs sont à l'écoute, ils veulent savoir tu es comment mhm. Je suis grand détail. Oui. Élancé, je suis de teint clair. Clair. Quand même baraqué. Oui. Surtout tracé quand même mignon, non Mignon, hein, mignon, quand même. Ok, donc euh, c'est super. Et vous mesurez combien de mètres 1m86. 1m86. Le poids 50, 60, 70, 80 Non, 86 kilos. 86 kilos C'est un basketteur ça Non, non, footballeur. Voilà. Mhm. Alors tu supportes quelle équipe pour la Cannes La Cannes, je supportais le Cameroun, mais ils sont plus là. Et maintenant Madagascar. Madagascar, <laughs> l'équipe surprise. Ouais, ouais. Ok, euh, super, donc on te souhaite une bonne chance. Merci. C'est le numéro 4. 4 mhm. Ok, super. Bonne chance à toi, mon ami Alex. Merci. Super. Ok, après Alex, euh, Michael Jordan, ou bien Ok, ça va Vas-y, euh, collez le micro. Allez-y. Oui, bonsoir, bonsoir. C'est comment le nom C'est Moïse Silva. Euh, Moïse, Silva, tu habites où J'habite à Guédiawaye. Guédiawaye, et tu représentes le Sénégal Ouais, je représente le Sénégal. Ok, nak Guédiawaye, ça se passe bien Ouais, Guédiawaye, neex na, alhamdoulilah. Ok, lan ngay wax sa mbokk Guédiawaye ñi nga xamantene xamuñu la nga mën décrire sa bob. Tu mesures combien de mètres Je fais 1m91 ou 92, je dirais. Non, copain, presque 2 mètres, toi. Ouais, presque 2 mètres, mon frère. 1 mètre 91. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Sécurité ou bien lutteur ou basketteur Ouais, ouais, on a tendance à croire que je suis un lutteur, mais bon, je suis pas un lutteur, je suis un histoire. Ça veut dire en français, on hôtesse de là. Et je vais, ça va chauffer, les gars, je l'ai dit depuis le début. Ça va chauffer, c'est-à-dire Ça va chauffer, je vais, laisser, je vais rien euh, laisser. Mais non, Alex et Peter, ils ont dit qu'ils vont rien laisser. Ils seront les premiers. Vous voir, vous voir. Oui, oui. Non, mais attends, attends, il est en train de se déshabiller. Non, mais attendez, les gars. Il est malade, le gars, là. Non, je le dis, ça va chauffer. J'habite à Gédéwaï, je vais vous montrer. Donc, wa Guédiouaï, gars, wa Gédéwaï, nous sommes écoutés. Gis ngeen ah? wa Guédiouaï simé ku ne ñene ñom ñokoy jël émission ba ah li na yom Moïse néna du len may dara ñom Peter dañuy dof dof ñom Alex dañuy dof lu mais Moïse n'a rien mais dara donc Moïse l'angle de que moi donne sa force sa particularité pour combattre samedi mais vous savez regardez gentleman. quand il y a une chaîne nyom Peter nyom Alex je suis un gentleman et je les fils les filles ils savent que je suis un beau gosse. regardez bien ok super donc les filles savent que tu es beau gosse et tu es un gentleman tu mesures presque 2 euh, mètres euh, donc chapeau chapeau à lui alors euh, ton numéro c'est le numéro combien mon numéro, c'est le numéro 7. Numéro 7 Oui. Ok, alors il faut rentrer où pour qu'on puisse voter pour le numéro 7 Il faut aller sur la page Miss and Master Made in Africa. Oui. Et vous allez, vous allez voir le, nom Moïse Silva. Je suis le numéro 7. Je vous, je vous dis, les gars, allez voter. C'est vous qui m'avez poussé à être là. Donc, allez voter, les gars. Vous savez de quoi je parle. Ok. Et il y aura ta photo là-bas Il y aura ma photo, oui. Ok, super. Donc, bonne chance. Eh, merci. Est-ce que tu as un cri de cœur à faire par rapport à l'événement de samedi, tout est nickel. Il n'y a pas de stress, il euh, n'y a pas de pression, il n'y a pas de détails à éclaircir. Non, chez nous, on ne connaît pas le stress. Ok. Les gens savent que de quoi je parle. À Gejawa, nous, on est. Confiant. On est confiant. On a été toujours confiant. Et ça va se savoir le jour J. Est-ce que vous, euh, les, mannequins, vous êtes au courant, bien sûr, euh, du, prix que vous allez avoir, le trophée que vous allez avoir, la médaille que vous allez avoir Parce que souvent aussi, c'est intéressant de le savoir. Euh, chez nous, par exemple, les footballeurs, ils savent qu'il y a la coupe, il y a la médaille d'or, médaille d'argent et tout. Est-ce que vous, vous savez, vous savez, vous avez quelques détails de cela En fait, je suis au courant que les gens qui, seront pris par le concours, pour les gens qui sont pris Bon, ils vont voyager, ça, je suis au courant, mais pour les autres choses, je sais pas. Bon, ils n'ont ils, ont encore rien dit. Il y aura une enveloppe de 10 ou 20 millions, j'espère. Euh, Peut-être, sinon, si, c'est le cas, là, je suis ravi parce que je sais que je vais prendre, je vais gagner. Tu vas gagner les 20 millions, ok. <laughs> Il est confiant, le monsieur. Merci à toi, mon frère. Et tu fais dédicace à qui en direct ah, je, fais, je fais une dédicace à tous les meufs que je connais, donc du coup. Chapeau. Chapeau. Ok. Respect. Merci Moïse, merci Alex, merci euh, Peter, Pete, merci bien sûr à Faye, euh, Adam. Et aussi, j'aimerais dire euh, tout à l'heure, mon projet à moi, c'est de sensibiliser la jeunesse. On a tendance à parler du développement d'un pays, mais un pays sans, sans, des valeurs, rien ne peut avancer. Il faut qu'on inculque des valeurs à la jeunesse. Nous sommes l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est à nous c'est à nous de montrer la bonne voie à nos, frères, à nos sœurs. Oui. Ouais, faire sortir la, jeunesse, leur montrer que la délinquance ne, la délinquance ne, nous, amène, ne nous amène, rien. À rien. C'est clair. c'est ça que je voulais dire. Merci, merci, Moïse, c'est très gentil. Merci pour les mots. Tout à l'heure, tu vas nous donner, bien sûr. C'est qui ton artiste préféré aujourd'hui Mon artiste préféré, c'est Is 814. Non No problème. Ok. Dierna. Donc, euh, tout à l'heure, à la fin de l'émission, on va faire une sélection pour vous tous. Euh, Is, Peter, toi, tu veux qu'elles sont après Is, euh, Peter. Donc, il m'entend pas. Alex, tu veux qu'elles sont après Quel est le son qui te fera plaisir après Yusundo. Ok, super. Et Peter, toi, tout à l'heure mon homonyme là. Merci à lui. Allez, rapidement, les trois qui nous restent avant d'accueillir la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Oui, le monsieur à ma gauche, euh, vous êtes près du micro de Moïse, allez-y. Euh, testez votre micro à vous d'abord, avant de voir. Bonsoir. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y. Bonsoir, c'est comment le nom Je dernier. Vas-y, mon frère. C'est bon, on t'entend. Moi, c'est Barry Ibrahim. Barry, tout clair, le Paul Non, je suis guinéen. Bari, un Guinéen. Vous étiez à la Coupe d'Afrique, vous Oui. Qui vous a <laughs> Algérie. Algérie Ouais. Qui nous dort, moi, dort <laughs> Oui. Quand Algérie, y'a nañu hein. Ouais. Dor Sénégal, dor Guinée. Oui. OK. Légui comme nga tok nga kan Supporte qui maintenant Le Sénégal. Hein. Tu supportes pas l'Algérie Non, jamais. <laughs> ok, c'est super. Alors vous avez une star euh, qui est au niveau de Liverpool, non Guinée Oui. Ou bien c'est pas c'est pas vous Du Guinée, du Guinée Bobo Non, je pense bien c'est Guinée qu'on a créé. Ah, qu'on a créé là. Ok. Il y a une Guinée-Bissau Non, Guinée Conakry. Conakry. Ouais. Ok, super. Donc, Barry de la Guinée, comment ça s'est passé ton histoire avec les 10 euh, Comment tu as fait pour euh, faire partie de ces 10 Bon, pour le moment du casting, je te parle, euh, je suis venu en retard. Ouais. Mais lorsqu'ils ont vu ma motivation et les critères, c'est en ce moment qu'on m'a appris mais yow si ñi fi nek na yow ya ci a ndaw. Euh, naka nga def pour gars yi tan la parce que ñom ñom ñom ñoom ñoo le mais euh, mais terewul yow bok nga ci oui c'est-à-dire le pourquoi. c'est parce que tout simplement je j'ai les critères d'abord et encore en même temps je suis bien tracé. T'es en forme ou quoi Tu as la forme Ouais. Ok, tu t'entraînes bien Ouais. Tu manges bien, tu bois bien, tu te couches tôt Tout. Ok. Ouais. Super. Alors, euh, Taï, euh, euh, les trois critères pour que la jeune fille qui nous écoute, qui s'appelle Fatou par exemple, puisse voter pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire à Fatou Vas-y, décris-toi, vente. D'abord, ma, première qualité, je suis séduisant. Oh là là, bravo. C'est tous les plans. La deuxième qualité, je tellement jovial. Jovial, oui impeccable en même temps. Impeccable. Super. Et tu mesures combien de mètres Je mesure 1m85 euh, sur une masse corporelle de 80, euh, de 80 kg. 80 kg. Ok. C'est quoi ton sport préféré Bon, moi, c'est le foot. Hein. Le football. Ok, euh, c'est super. Alors, bonne chance à toi. Et qu'est-ce que tu dis à tes amis, les Peter, les Moïse, qui sont tellement confiants, qui disent, qui sont même prêts en pleine émission à se déshabiller et dire qu'ils vont vous battre ça sera facile pour eux, selon toi Pour les Moïse, les Peter et, autres là Ils se croient les, les, stars. Ils disent que bon, les Barry et tout, ils vont prendre 9 ou avant-dernier quoi. On sait On sait En tout cas, moi, je suis confiance en moi. Et encore, je ne baisserai jamais les bras tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Ouais. Mais bon, chacun a sa manière de faire, manière de, eh, manière de faire la créativité. où est-ce que tu vas aller gagner selon toi Faut les dire. Parce que une fois, si je te fixe, tu vas tirer ta révérence. Oh là là, donc tu vas fixer les jurys, ah tu vas fixer les Alex, les Moïse et autres. Bravo mon frère. Car, euh, car le public, je considère le public comme un petit frère. Super. Ouais. ok, Barry. Encore, je sais que je défile très bien encore. Super. Tu remercies qui, Barry Barry Bon, je remercie toute la famille de, à, côté de Sacré-Cœur 3. Oui. Surtout ma grande sœur Sally, Sali Barry. Sally Barry qui, qui m'a toujours motivé pour, l'événement. Ok. je le salue Super, c'est important. Merci. Et quelle est le son qui te fera plaisir euh, juste après Bon, moi, ici, au Sénégal, j'aime l'artiste là, comment elle s'appelle Queen Bees Queen Bees, <laughs> Queen Bees donc j'ai la Queen Bees. ok ok. Super. Merci à toi, Barry Barry. J'ai également Queen Bees, un I814, un Yusundur. Et pour mon ami Peter aussi, on ne l'oublie pas. Hein. Bon, pour le numéro. Et le numéro Oui, j'ai le numéro 5. Candidat, numéro 5. Candidat 5, Barry Super. Donc, euh, qu'est-ce que tu demandes au public Pour le numéro 5. Oui, je vais juste dire le public de, de voter pour moi. Oui la première des choses. Euh, la deuxième des choses, c'est venir participer le, jour de l'événement. Ok. Et parce que ce jour-là, ça sera du lourd. Ça sera du lourd. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, l'avant-dernier master, bien sûr, va se présenter. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est comment le nom C'est Papa Maradjalo. Papa, Papa Maradjalo Il est de quelle nationalité Papa Maradjalo Sénégalais. Oui. Logatoire. Oui. Mais on m'appelle Baby Sauce. Baby Baby Sauce. Baby Sauce C'est mon nom d'artiste. <laughs> ah bon, tu es artiste Ouais, je suis guitariste. Guitariste, il fallait amener la guitare. Ouais. Toi aussi, tu as déconné, mon frère. Ouais, mais la prochaine fois. Après le défilé, hein, on va programmer une émission spéciale avec toi. Inch'Allah. Super. Et comment tu... je suis euh, basketteur, quoi. Tu es basketteur aussi Ouais. Et tu joues Bon, j'étais euh, à, Loga, ouais, Basket Club, championnat premier division. Ah bon Mais malheureusement, cette année, j'ai arrêté à concentrer sur mon domaine, le mannequinat et le tout mannequinat et, et le domaine artistique, la musique. Super, mais n'empêche, il y sport tout Tu mesures 1m94. Oui, combien de kilos euh, Je ne sais plus, mais 88 à peu près. 88, ok. Quelles sont tes qualités, toi Bon, mes qualités, bon, c'est beaucoup parce que en fait, dans le domaine, euh, je peux dire que c'est mon domaine de prédilection. lan ak lan mooy sa qualité yow. fan mooy sa fort. sama fort waaw. booy yaa leen dàq bët. waaye yaa leen gën a jantal yaa leen gën a sa fort fan. ça c'est vrai avec le regard et tout ça sur le podium la démarche donc euh, si vous me voyez euh, vous savez que c'est mon domaine quoi maîtrise quoi, c'est ton domaine quoi. Voilà. Ok, tu es lequel numéro Je suis le numéro 2. Numéro 2. Lan ngay ñaax gaay yi lay déglu kon. Waaw, xana ñu jappalé ñu rek, voter ñu et tout ça parce que loolu lañu am pour le moment, on va tout faire, tout donner. Donc nañu jappalé voter ñi juste ça. Yo yaay numéro 2 Ma numéro 2. ok yow yaa ngi am yaakaar ak ñoom Moïse ñoom Alex ñoom Peter gars yi fii ñoom bari gars yi nee duñ la meer dara de copain. ba pourquoi pas du yomb de. que le meilleur gagne. yaa ngi am yaakaar. xamante nan bu baax ok ñoom xam nañ ne xam ne yow star bi yaa ko nar a jël. ah incha en tout cas dama ko jàppee comme ñu bëri passion la ko jàppee mais man sama profession la quoi. ok kon yow profession ko non ko dara may dara Peter. never dara du ma ko may. ok <laughs> yomb. kan ngay remercier. bon maa ngi remercier euh, pratiquement ñëpp samay euh, Sylvain aussi parce que concept bi dafa nice vraiment mu nekk lu man euh, sama sama yëf la quoi au fait sama yëf la quoi vraiment gars yi japp nañ ci bu baax sponsor et tout ça donc di nuyu aussi ñi may déglu ma famille avant tout di leen nuyu yeen tamit di leen bëggee jaajëf frère jaajëf jaajëf mm-hmm. Mm-hmm. respect yow tamit di la bégg ah hein. donc euh, di leen wax ne am na ay jigéen yu bëri ñu ngi kontaan si seen ay kàddu mm-hmm. ñoom sax ñu ngi may laajte seen ay numéro donc après il faut ñu joxe benn numéro boo xam ne ku si soxla numéro 2 bi ak 3 bi dinañ dinañ ko tasaare mais xale yu jigéen ñi nañ kontaan nañ surtout sans waay ba mu simee ko kii euh, ku tudd Moïse dafa am ku tudd Moïse ku simee ko fii ok fenn gel bu tudd Fatima waay nee na kontaan na si souverainement bi ah Fatima dafa bëgg góor ok euh, di ko remercier Aïcha le dernier sama mbër bi mbër ay ca mbër cheikh bi ziar nañ la jaame fii la ëppee ban cheikh nga si waxal fii wala ji ñaari cheikh yëpp ah <laughs> naan ni télé du réer ok kon nara réer juum ah gis nga c'est comment non routier waaw copain sa tur dëgg nga naa ñu ay routier routier tur la sama tur dëgg Abdourahmane Sissé mais les gens gars gars pas non gars ah bon gars musique de. dama musique naa <laughs> ok nañ la muy. tour Sissé, muy tu habites où. j'habite à Westfort. Westfort, et ça se quartier des bandits. ok quartier bandits sénégalais Sénégalais. ok, il y a une mesure combien de mètres Je mesure 1m85. 85. 85. 90 kg kg 85 kg. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis mannequin profession oui. euh, et je suis dans l'agence UELA. Oui. En même temps, je suis euh, gérant d'appartement meublé. Ah bon Wesh. Et des parkings. Donc, il loué à AP. Donc, il loué à AP. Boulonné, après, nous devons dire le Ok, bien. Donc, après, il <laughs> faut que tu ce numéro. Et je suis menuisier en même temps. Hein Je suis menuisier en même temps. Menuisier, ah bon Donc, il faut faire armoire du bar, à la du bar. Eh ouais. Et sur restaurant. Ah bon ah Ouais, cuisinier. tu embrasses beaucoup, beaucoup de métiers. Ah bon ah Ouais. Copain, yo, après, faut me dire, que gars, seulement ben, ben 10 000 fois, puis un millionnaire. En fait, tu l'homme à L'homme à tout faire. Ouais. Ok, super. Et comme sport, euh, qu'est-ce que tu fais Quand tu sport, sport euh, ou bien tu maintiens Non, je fais le sport rally. Euh, rallye. Rallye. Ouais. Ok. Motocourse Moto. à Singapour. Super. D'habitude. Super. Félicitations pour tout cela. Comment tu as fait pour adhérer au 10 euh, en fait, euh, j'ai pas été euh, le jour du casting. Du coup, c'est mon ami qui m'a envoyé le message. Oui. Sous. Soit disant qu'il y a un message qui se passe. Après, c'est là que je me suis représenté le jour du répétition. Okay. Après, Sylvain m'a vie. il m'a dit Est-ce que je suis intéressé Je lui ai dit Ouais. du coup, c'est là que. Mhm. Mais après avoir entendu les Moïse, Alex, Peter et autres, est-ce que Tito, nga ne ouais, ça ouais man, est-ce que waruma reculer deux pas, mané ne xaaral ma dem parce que gars yi ma gis nii dañu tàng de ay ñii di sumee ko ay souvènement vie, ay Peter naan du leen may dara fii <laughs> ah le boy guinéen la bari tellement confiant tu as t'as pas peur toi. En fait euh, ça me fait rire. Ah ils te font rire là les gars là ils te font rire. Ah, non mais pourquoi? Parce qu'ils me font rire. Euh, il y a Alex qui voulait se déshabiller tout à l'heure. Oui, il était prêt à se déshabiller pour vous montrer il a ses tatouages, euh, il a ses muscles et oh, tout. Il y a Moïse qui voulait se déshabiller soi-disant. Oui. Il y a Alex qui est là avec les muscles tracés. Alex, non, il a enlevé même les euh, boutons de sa chemise. Dans la vie, euh, il y a chacun avec ses petits trucs. Moi, j'ai des clés pour les déviser. Ah bon Et quand je dévise, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. <laughs> Donc tu vas les déviser eux tous. C'est déjà dévisé. <laughs> ok. Alors quelles sont tes qualités toi Qu'est-ce qui, peut faire euh, voter, euh, bien sûr, Aïcha, Mounas qui sont à l'écoute Aïcha, Mounas. Bon, mes qualités dans la première, c'est. Je suis cool, sympa. Je n'ai pas de problème. Je suis rigolo, comédien en même temps. Et je suis élancé avec des muscles que je peux remuer tous mes muscles. Le ventre, la, poitrine, ah les cuisses, les fesses. Non, c'est super ça. Raison pour laquelle je dis à Aïcha, Maimouna, Michou et tout, ah. venez le jour je ne ratez surtout pas parce que ça va être quelque chose de chou. Hein. Et eh, tu es quel numéro Je euh, suis le numéro 10, numéro routier. Le Sadio Mané. Le Sadio Mané, voilà. Alors suis le leader. Tu es le leader Je Suis leur leader. Ok, Sans moi, ils sont rien. Ok. Donc toi, si jamais, non, selon toi, quoi, je sais que tu vas prendre le premier, comme tu le dis. Euh, le numéro 2, le numéro 2 et le numéro 3, si tu veux le donner, tu allais le donner à, qui Tu connais tout le groupe, les 10. Tu allais le donner à qui Le 2 et le 3 Le 2 et le 3, je vais les laisser se battre entre eux. Mais je sais, sûr et certain. Que, le, numéro 1, c'est pour toi. Ça me revient. Parce que le numéro 10. Il est confiant. À 100%. Ok. Et quel est le son qui fera plaisir à Routier Le son qui me fera plaisir, c'est le son de Ariane Ouais. Ok. Super, j'ai Celui qui chante Amina. Yeah. Parce que le son, c'est le son à ma femme. C'est le son préféré. Elle adore ça, ta femme. Elle adore ça. Super. Et toi, tu aimes trop ta femme. Je kiffe trop ma femme. Oh là là, c'est Mimi Il y a un seul marié parmi vous dix Parmi les dix, il y a un seul marié ou bien les autres aussi Il y en a Il y en a qui sont mariés ou bien tous célibataires En fait, je suis pas encore marié, je suis célibataire, mais je considère ma femme comme ah, ok, ta copine, tu l'appelles ma femme Ouais, ok. Respect. Respect à routier. Respect à routier. <laughs> Euh, les neuf autres aussi célibataires comme routier ou bien il y en a qui sont déjà. Non, pas encore. Ils n'ont qu'à dire le nom de leur copine comme moi. Voilà, quoi. On va essayer de voir. S'ils sont ah confiants à 100%. Il y a des fidèles, il y a des fidèles là. Ouais. Ok, vous êtes confiants les gars. On est en direct. Hein. Allez, vas-y. Il y a le monde qui regarde. Hein. Attention. Ouais, j'ose dire, moi je suis célibataire. Ouais, ouais, ouais, ça c'est sûr. Non, non, le nom de ta copine, frère. Si t'es confiant. Écoute, écoute. Allez, Alex, Alex, vas-y, Alex, vas-y. Non, je veux dire. Alex veut pas parler. Sous. Il vous met en confrontation avec le public. Hein. les gars, là, là, là. Il y a Moïse qui est en train d'hésiter. Je vois que les gars, ils sont pas encore. Puis, je, lui dis que le, gars, il comprend pas. Le jour J, il va comprendre. <laughs> ok, alors Sylvain, un dernier mot, vas-y, vas-y, vas-y, Sylvain, un, dernier mot de bye-bye, euh, bien sûr, de remerciement et tout. Vas-y, Sylvain, euh, quel est ton mot de bye-bye Qu'est-ce que tu as envie de dire comme dernier mot je remercie le groupe IGFM, je remercie King FM, je, remercie surtout les jumeaux PNG, car l'émission a été vraiment euh, une grande réussite et on espère bien qu'ils seront parmi nous le samedi. Inch'Allah, sera Ça sera du feu, ne pas dire le volcan. Ok, il y a eu beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles qui souhaitent avoir un des numéros des mannequins, un des numéros des jeunes filles. Alors, on peut donner tous les numéros, mais est-ce qu'on peut avoir à nouveau ton numéro pour que ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui écoutent, qui souhaitent avoir les contacts des Moïse, des Alex ou bien des jeunes filles puissent t'appeler toi personnellement Donc, tu, tu, tu pourras leur, euh, vu que c'est toi qui as amené tous ces jeunes garçons et jeunes filles, est-ce que tu peux nous redonner ton contact D'accord, mon contact c'est le 78 78 104

pour un show de malade. Super, c'est du lourd. Merci beaucoup. Puis je dis à Eva de voter pour moi. Je, fais un appel. Ok. je sais qui va voter pour moi. Elle va voter pour toi. Je la suis toujours. Et puis merci aussi, un hein. euh, merci pour l'émission. Franchement, à part, c'est quelque chose de ouf que tout le monde rêvait. Hein. Franchement, parce qu'aujourd'hui, il y a certains mannequins. En fait, c'est pas la première émission que je fasse. C'est pas aussi euh, le premier message que je participe. Mais je vois que celui-là, c'est quelque chose de ouf. Et je remercie surtout Sylvain, parce qu'à chaque déplacement, on a nos transports. Il n'y a rien qui manque, franchement pas. Euh, tout à l'heure, je, t'ai entendu parler, soit disant que si on a des logements, bien on, ne manque pas de logements. Parce qu'avec Sylvain, tout est OK. Tout est nickel. Voilà, on est toujours tranquille. Et puis, c'est une famille. Hein. Soit disant tout à l'heure, je taquine, mais c'est une famille. Ce sont des frères. On se connaît tous. Au moment de répétition, si tu, sais, si tu es là, tu vas voir ça, c'est une grande famille. Voilà, ça, c'est une grande famille. Et aussi, G s'il vous plaît, le samedi, si je ne vous vois pas, moi, je ne vais pas marcher. Non, t'inquiète, on sera là de la partie. Si je ne vous vois pas les deux <laughs> uh-huh. jumeaux, en fait, j'aurais envie de voir les deux jumeaux devant. Les deux jumeaux. Pour marcher. Dierna. Allez, bonne chance à vous tous, les gars. merci, on est tous avec Attention, on va accueillir la paroisse Saint-Paul de grand Mais avant cela, on va aller en Égypte, bien sûr, écouter Grégoire Omnisport et puis juste après, revenir. Alors sans tarder bien sûr, on va écouter Grégoire Omnisport et puis euh, juste après bien sûr, euh, préparez-vous euh, les auditeurs avec les jeunes de Grand Yoff bien sûr. Sans tarder, euh, attends, je vais voir euh, Grégoire Omnisport. Qu'est-ce qu'il nous amène ce soir Voilà, c'est bon. Donc les auditeurs, on va écouter euh, Grégoire Omnisport. On va aller en Égypte. Préparez-vous. C'est parti avec Grégoire Omnisport et puis juste après nos invités. Let's go auditeurs de la King FM 99.4, vous êtes toujours en direct de votre émission préférée, Pinji Show, avec votre ami Grégoire Omnichol, qui va vous mettre dans l'ambiance des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je vais vous mettre au parfum de l'historique des confrontations entre le Bénin et le Sénégal. Donc, Bénin-Sénégal, Dayanen 5 fois, 4 victoires sénégalaises pour un match nul. Donc, premier match, c'était en 1982, match amical Londres, Sénégal-Dorco, un but à 0. Deuxième match, c'était lors des premiers tours des qualifications de la Coupe du Monde 2002 entre le Sénégal et le Bénin. Donc Sénégal-Bénin, ñoo premier tour avant que le Sénégal ne se qualifie pour les phases de poule avec le Maroc, donc l'Égypte, l'Algérie et la Namibie. Donc premier tour du Sénégal-Bénin, premier match abi, c'était le 9 avril 2000 au stade de l'Amitié de Cotonou. Moussa Ndiaye mounir donc, Oketola égalisé, 33e minute de jeu, donc un but partout. Match de retour au stade à à seconde. Sénégal donc un but à 0 grâce à un but de Cher Sidiba. Donc, 5 matchs, 4 victoires pour le Sénégal et un match nul. Donc, match Binak parce que ça sera une autre paire de matchs parce que Benin Wayanene, ils ont les épaules assez larges, ils ont les capacités d'aller jusqu'au parce qu'ils ont éliminé un favori du tournoi, le Maroc. Parce que Benin, ils ont donc un système très très dense, un système très très défensif avec trois défenseurs centraux, deux pistons 2000 récupérateurs Adeoti et Stéphane Sessegnon et une attaque de feu avec Sosu et, Dosu. Donc Soku et Dosu qui jouent donc, sur les ailes, bien accompagnés par l'excellent ou bien l'expérimenté Michael Poté, 34 ans. Donc Soku et Dosu sont des ailiers qui sont capables de faire la différence sur les ailes. Donc Sabali a Kidi. Damien Gassama nañ am ay clients sans compter sur Mama le piston droit et donc Imuru le piston gauche qui a apporté le surnom donc ça sera un match des ailes donc les ailes pour gagner Eli, je pense que gagner match ça sera un match très très difficile sur les ailes donc Gassama Sabali, Sadio et et de Keita qui sera probablement titulaire avec l'absence probable potentielle de Ismaël Sar, blessé et qui est très très incertain pour le match de demain donc dina un match pour nous, et on espère que Aliou va nous sortir donc un schéma tactique qui va contrecarrer donc les Béninois parce que Michel Dussier c'est un coach très très tactique on l'a vu face au Maroc il a subi il a fait le doron et il a réussi à mener le Maroc au tir et à l'emporter parce que nous wax ne ils ont de très bons joueurs un jeu très très collectif. Ils ont Stéphane Sosignon qui est un joueur très très expérimenté. Ils ont un très bon gardien, donc Saturnin Alakbe, qui a été le cauchemar des Marocains. Donc attention au Sénégal. Il faut que le euh, Sénégal fasse attention face au Bénin. Essayez de respecter l'adversaire et de tout faire pour contrecarrer la défense à 5 du Bénin. Donc il faut essayer donc, de percer donc, les ailes. Donc Eli, c'est Eli mais on pourra les percer avec euh, le virtuel Sayomane, Mbaïna et aussi le soutien de en Sévé en meneur de jeu. Donc ça sera un match très difficile parce que Bénin, donc il va nous apporter un bloc bas aussi. Donc Sénégal donc il faudra que Sénégal réinvente au diamant, donc solide derrière mais aussi efficace devant pour s'imposer face au Bénin. Donc autre nouvelle, Kerpen Diata sera disponible. Donc heureusement, Kerpen Diata sera apte pour le match de demain. Il était incertain mais Kerpen Diata ne jouait contre pas à Alfred Ndiaye qui est donc complètement sur la donc Alfred Ndiaye est forfait pour le match. Ismaël Sarr est très incertain, mais probablement il file vers un forfait. Donc Bénin-Sénégal, ça sera un match très très difficile pour les Lions du Sénégal, même si le Sénégal a les atouts pour s'imposer, mais le match ça sera très très difficile parce que Benin du face au Maroc, il joue avec un bloc bas, Cinq défenseurs, donc ça sera donc un match dur pour les Sénégalais. Il faudra être technique, rapide et surtout efficace. Voir occasion, il faudra concrétiser les occasions pour s'imposer face au Bénin. À Sayo Mané de marquer et de passer Henri Camara et devenir le seul meilleur buteur des Lions du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations. Dom Ndiaye, Warul Tir, Warul Ragal, et eh, c'était Grégoire Omnisport, il n'est pas du tout normal les gars là. Bonne chance à nos du Sénégal, c'est demain contre Belé. Allez les lions du Sénégal On continue l'ambiance, le show jusqu'à zéro bien sûr, ils sont déjà là, bien installés. Carmen Saint-Paul de Grand Yoff, au collège Yassine Chandoum, c'est ce samedi l'événement. Tous le Sénégal en parle. PNJ, seront là-bas pour animer les concerts, la soirée, discothèque internationale. Avec Dave Donugis, Arlo Break Paradise, Bastion. Eh. Hey oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yes, oh, yeah. Ok, Mr. G, alors ils sont déjà là en place, mais avant de les dire un petit bonsoir, on va écouter rapidement ce qui va se passer ce vendredi, ce samedi, ce dimanche avec la paroisse Saint-Paul de grand Et puis juste après, on revient. Let's go. Kermesse, les 72 heures de la paroisse Saint-Paul de grand Les 12, 13 et 14 juillet au collège cardinal yacinthe Tchandoum. Le vendredi 12, la grande soirée salsa avec l'orchestre Baobab le Grand Baobab. l'orchestre Baobab au grand complet à partir de 23h. Prévente 3500, jour J 4000 francs, VIP 10 000. La grande kermesse de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff, Fofo à Fofo Le samedi, ouverture de la kermesse à partir de 17h. Concert à partir de 19h. Deep Gis, en grand concert. Oui, 17h New 19h Deep Gis, le groupe Brick Paradise. Bass Thioung waaye yow fii naan na neex daal Bass dafa ni kaat di fàttaliku Le concert sera celui d'une grande soirée discothèque internationale avec les jumeaux PNJ en clinique 2000 francs. Le dimanche, repas autour de la famille Saint-Paul avec le groupe Asiko de Grand Yoff. Prix du repas 4000 francs. L'après-midi avec Doudou et plein d'autres surprises. Affaire Bidou Yambodé, Doudou fera-t-il des vidéos Mais oui, à la grande carrière paroisse Saint-Paul de grand les 12, 13 et 14 juillet au collège Cardinal Yacinthe Tchandoum, ici à grand Voilà donc c'était la page pub, l'événement, vous avez compris, le VSD, ça sera magique. On va oui. dire bonsoir Master P. Oui, euh, ils sont déjà là bien sûr, euh, mes invités, la paroisse Saint-Paul de Grand en force. Mais tey mon euh, dama nous ñu ñu bien bien nous sommes quoi parce qu'il paraît qu'il y a des choristes là-dedans Ils nous respectent ils nous ay choristes nous hein. respectent. Chantal Ok, tout chante le cran, tassa, hey. Mais <laughs> eh. nakala Riba, riba, riba, riba. Namuna le copain. C'est que dama la année année mais Non, désormais 24 heures sur 24, 5 jours sur 5, 7 jours. Ok, super. Comment il va? jaajëf waay ngi am jam. ñu am jàmm peace love and harmony. muy cool ñu cool yow. on est prêt pour le VSD. Ya gëna xam. ok euh, super hein, parce que auditeurs yi ñu ngi déglu te tey euh, balaa émission bi di jeex Dina may deux entrées yo xamante bien sûr pour euh, concert bi parce que am a ay artistes yi ngeen lim fi damay laaj après auditeurs est-ce que déglu nañ sport bi bu baax ak yan artistes ñoo fa euh, donc euh, très rapidement ñu allons la nga présenté wu nga wax ñu ban rôle ngay joué ñenn ñi tamit présenté wu et puis après ñu ñëw ci programme Bon, pays joie, mes frères et sœurs. Bon, moi, je me nomme Sébastien Gomis. Voilà, je suis de la commission communication de la paroisse Saint-Paul de Grand pour la Kermesse.

Euh, ces dernières années, euh, PNG anime vos kermesses, notamment le concert et, la soirée. Le pourquoi Bon, avant tout, comme nous l'avons dit, il faut faire la charine, il y a le Là où deux ou trois personnes se réunissent à je suis au milieu d'eux. Bon, de ce fait, l'ol monu bolé, boole le cristal monu bolé. D'abord, déjà oui déjà loolu duñ ko waxati loolu dafa nek yow yaa ma non. en en plus vous êtes des frères vous êtes fidèles à nous, envers nous. Vraiment, vous avez beaucoup de respect envers la paroisse Saint-Paul de grand euf Il y ko une quoi continuité quoi voilà c'est ça. mais est-ce que vous êtes satisfait des dernières années que vous avez passées avec PNJ concerts soirées PNJ nous avons animé est-ce que réellement vous êtes vous êtes satisfait de ces trois dernières années yi nga avez passé PNJ lors de vos spectacles. mais bien sûr bien sûr nous sommes très très très satisfaits parce que loolu su amulone kon tay duñ fi nek quoi. loolu mo am je me m'en rends compte quoi parce que chaque euh, année dañuy gëna nek high level. high level su ñu inee one une two. benen yoon une tri ma xam quoi. ok c'est à l'infini quoi. super ok après c'est vous, bien sûr va se présenter celui qui est au milieu le mannequin bien sûr de la maison hein <laughs> Aïcha il va se présenter. <laughs> Ouais, moi, je m'en Mais quel muy reetaan quoi, dama wax la man kay rek muy reetaan. Xam naa mu naa et puis bul jaay sama coof bi de yow. <laughs> Bah, moi, je mon nom euh, Julien Gomis. Euh, ñu gën ma xamee si euh, Ziggy. wala Ziggy Marley doomu Grand Yoff doomu Saint-Paul. Yeah, Julien yow à comme Sebou moom lu muy occupé Julien lan lay occupé si biir paroisse bi. Bon maa ngi commission communication.

te tey euh, lépp lu xew ci dëkk daal jeunes yi la te dëkk bi jeunes yi lay laaj comme boog foofu lañ gën a war a mën a taxawee quoi. merci beaucoup Julien ñu soxna si ñu bàyyi la nga nuyu ñu balaa ñu ñëw si programme bi gars yi c'est comment le nom mademoiselle ou madame euh, xëjal ko micro bi c'est possible voilà. bonsoir voilà yëkkati ko léegi tuuti. Uh-huh. vas-y c'est bon. voilà bonsoir à tous moi c'est Rose Gassama commission communication Kermesse. Rose Gassaman, tu es choriste là-bas, au niveau de la paroisse aussi ou bien J'étais choriste. Pardon J'étais. Tu étais choriste, oui, parce que vous avez une belle voix là. Est-ce que vous nous avez une affaire de 30 secondes avec Bunda Walek Nous sentir voix, puis Rose. Nous représenter à Saint-Paul. dama koy denc ba kii ba faa. Mais ñu ben waay bàyyi yooyu waay bàyyi rek ba mon âme béni le Seigneur boobu rek ñu xool baat bi vas-y. vas-y vas-y. vas-y waay. Mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. <laughs> Bravo Rose, Rose, bonne euh, poste occupée ici, comité Communication. Communication. Mais, euh, je gère plutôt euh, le dimanche. tout ce qui est programme oui. dimanche. donc dimanche bi dinañ ci ñëwaat léegi dinañ la joxaat de bi oui le monsieur en blanc. Allez-y, euh, votre micro passe bien. Allez-y, prenez votre micro à vous. Euh, moi, c'est Augustin Gomis. nous sommes moo Nando Nando Bujida. Eh, Nando. <laughs> Nando ban poste ngay occupé aussi. ah que nga Nando vous occupé. Bonne poste ngay occupé ici, si comité bi euh, ban poste ngay occupé si comité bi. commission communication là. de communication Nando xam nga tam si. ok yow ban jour lañ la dénk V V bi wala S bi wala D bi. non D bi. D bi kon yow ak Rose yéen a koy bokk. seen duo bi garaaw na de <laughs> ah. seen duo de chaque vie. black black and white waaw <laughs> <laughs> ok alors euh, mon ami mon frère de longtemps bien sûr toujours fidèle il est là il va se présenter oui. Oui, nous c'est comment le nom Le nom c'est Bertrand Gomis. Bertrand, mon ami Bertrand, comment il va il va très bien. Il est cool waaw sant yàlla. l'ami de Maurice. waaw waaw leer. Bertrand <laughs> ban poste ngay occupé si kër gi. bon man adjoint euh, adjoint wu Ziggy la maa ak moom ñoo ñoo gérer kii wu kii samedi bi quoi. tout tout ce qui est samedi. ok yéen la gars yi di sonal souvent. waaw mais champion man de ku ñëw si man rek ma leen gis leen zigi gis leen. sama ko fee waaw comme ça kenn du ma sonal ma mais puis yéegagu ma ma leen gars man wax rek laay def man yoruma liste bi. gis nga gis nga gars yi mais c'est difficile un rôle bi ñu leen dénk tu vois le fait de satisfaire tous ces jeunes là mm-hmm. artistes yëpp bëgg ñëw mm-hmm. jouer simple Grand Yoff la fête bu le le deep foofu le dëkk et tout ñata artistes ñoo bëgg ñoo prester jour concert bobu naka ngeen ni def pour génn si parce que da nga xam ben low d'artistes jeune artistes ak lot grosse pointure ñi nga xam ne ñoy tëj concert bi naka ngeen ni def pour sélectionner artistes yu ndaw yu wara jouer première partie bi donc euh, je pense que euh, On, on, on, travaille surtout, surtout en famille. Lol, lol, lol, sous, sous, sous le contrôle de, de mm-hmm te tamit artiste yi avant kermesse bi su desee ay ay ay deux mois yoonu si la ñu ubbi liste après na si la commencé commencé ñëw di di bind seen tour oui léegi après na si la ñuy xool ban ban ban ban ban nombre la parce que évidemment ñëpp ñëpp du du ñu mën a jouer exactement c' est quelque chose de deux heures trois heures de temps donc on arrive à gérer cela surtout en famille on a une bonne communication entre nous ok super alors les auditeurs ils sont nombreux à écouter maintenant on va parler du programme rapidement le vendredi le samedi et le dimanche la paroisse Saint-Paul de grand en spécial kermesse la fête patronale la wala la c'est quoi exactement VSD Là, mooy bon VSD grande kermesse euh, paroisse Saint-Paul de donc kermesse annuelle annuelle comme cathédrale nous avons amee kermesse Sainte-Thérèse Saint-Jo et tout yéen tamit da ngeen am seen kermesse su bopp. kermesse bu gën Sénégal. non non copain waaye léegi cathédrale noo koy def non non non bu gën a mag Sénégal waxuñu euh, paroisse bu gën mhm. cathédrale hors pair là. ok mais kermesse bu gën Sénégal Sénégal. Sénégal ok. Saint-Paul de Grand Saint-Paul de Grand Yoff. quand c'est important là. kañ lay am kañ lay xew. Euh, le 12 13. 14 juillet. ok vendredi samedi dimanche vendredi lan am parce que Sénégal n'est a de déglu tout à l'heure demain laajte auditeurs yi ban c'est un xew préféré vas-y vendredi samedi dimanche vendredi lan bon euh, pour le vendredi 12 juillet on aura comme programme la grande soirée salsa avec le grand orchestre Baobab les tickets de la prévente c'est à 3500 francs et le jour J c'est à 4000 francs. Ça va, bàyyi ko mu wax waay bàyyi ki ngay ree waay non bàyyi ko mu ree xam na fu muy <laughs> ok ko. orchestre Baobab vendredi la bonne heure là. à partir de 23 23h, heures commencer. commencé ba h h du matin hein. voilà. dîner suivi de soirée ou bien d'un am dîner. non de am quelque chose à grignoter tamit. léegi 3500 bi ticket bi pour assister soirée bi la wala day am coob pour entrée

xam nga ne high level la. ok super donc 10 000 mooy VIP loolu vendredi la. orchestre Baobab ah. Uh-huh. ñoom ñoo koy coacher fan lay amee le lieu. c'est au collège cardinal Yacine Thiandoum. Yacine Thiandoum gars dañuy dégg Yacine Thiandoum mais fan la nekkee si dakaar bon Yacine Thiandoum mu ngi nekk si HLM Grand Yoff si Grand Yoff la nekk mais parti yu foofu HLM Grand Yoff nañ koy wooyee voilà. ku ñëw ba fan ngay laajte Yacine Thiandoum exactement parce que bëgg nañ xam euh, fait. soo ñëwee ba fan nga laajte wala lan ngay wax taximaan bi. taximaan bi mun nga ko né so ñëwee ba ba so wàccee pont bi pont bi mel ni dem euh, Liberté 6 faut si je me trompe pas ñoo ngi koy rue rue rue yassine Thiandoum avenue yassine Chandou, avenue yassine Thiandoum nañ koy wooyee. ok voilà c'est super c'est important donc le vendredi bi la 3500 moins prévente jour J 4000 le VIP 10 000 francs. 10 francs jeune garçon comme jeune fille l'entrée elle est payante pour tout le monde. waaw ah, mais pas avec ak maire yi du yomb de duñ ko baye kenn. Mais pour paay ak mais jeunes yi am nañ droit ñëw tamit vendredi. oui oui am nañu droit parce que loolu tamit euh, chacun est libre Hein? chacun est libre oui. ok mais c'est plus pour les grandes personnes. yaa ma gën non vendredi paay ak maire yi nañ ko jagle ok super léegi vendredi bi su jeexee samedi euh, samedi kan lañ dénk samedi bi gars yi fii. Euh, programme samedi bi laa bëgg ngeen wax ma. ba samedi bi. auditeurs yi déglu leen bu baax nak samedi bi c'est important parce que dama leni poser après ben question. samedi bi à partir de 16h dañuy def ouverture bi avec euh, les majorettes de Saint-Paul mooy euh, suñu xale ay CVAV lañu yu bëgg Saint-Paul bëgg li ñuy def kon Saint-Paul dañu am ay majorettes. waay 16h pile majorettes yi dañu pressé ñoom ñooy ubbi kermesse. ñooy ubbi kermesse bi euh, suñ ci paree à 17h bon ñu ñëw ak animation bu ndaw ak PNJ comme yenn comme d'habitude rek 16h da leen fay fekk heure de rigueur loolu lañ leen tàmbal te loolu ngeen xam. voilà suñu paree loolu à 20h ñu démarrer. concert bi ok mais avant ñu démarrer concert bi papa yaay doom dañu bëggoon ñëw si kermesse bi eh, kermesse mooy lan parce que dañuy dégg kermesse kermesse mais kermesse mooy lan exactement ak suñu ñëwee si kermesse bi yan loo lañ fa nar a fekk parce que jamono ji kermesse yi amatul loo dañ ko remarqué. kan baa ngi fi est-ce que dinañ am ay télé yu ñu war a gagné maa ngi dégg ne am na ay congélateur sax yoo xam ne ay tombola la est-ce que mun nañ am ay quelques aperçus si si si si seen kermesse bi lan mooy kermesse ak yan loolu lañ ñu war a gagné. bon euh, kermesse euh, moment de détente la moment de génn en famille xam nga xale yi mun a distraire am yenn. day am ay stand yoo xam ne dañ ciy jaay lii ak lëla. waaw day am stand yoo xamante ne dañuy jaay ay lekk am na ay sponsor yoo xamante ne dañuy ñëw indi seen produit xam nga di ko fa jaayaale. léegi suñuy stand dañuy jënd ay paquetu ay lot. xam nga ay benn somb bu mag ak yenn bonne volonté yoo xamante ne bon dañuy andi seen i apport ci kermesse bi loo yooyu noonu la ñuy jël ñii dañuy maye ay frigo ñii dañuy maye ay scooter tu vois hmm. mais xam nga yooyu noonu yëpp ñu jël ko daf ko ay loo am benn jeu boo xam ne jeu daf ko bëgg mooy jeu penalty bi fu ñuy tegee bal bi ak benn pën nekk fi xam nga Sadio Mané lu muy raté penalty yi dafa bëri dañu bëggoon suñ ñëwee Saint-Paul Grand Yoff xale yu góor yi di fa entraîné wu pour mun a gagné est-ce que loolu dina bokk si si si jeu yi bon euh, soo amul moom foog ngeen créé ko samedi sa amul ay bon sec c'est-à-dire moy pneu bobu di def ni ñu tek bal bi à 10 mètres. <laughs> waaw dinañ jéem comme gaay yi ñëpp ñu ngi déglu te euh, comité bi bo xolé ñëpp ñu ngi déglu ci affaire bi gaay dinañ jéem a créer xam nga lii nii mooy comme ni ñu koy waxee rek l'appétit vient en mangeant. voilà li ngeen soxlo lo leen leen di defaral. ok <laughs> voilà. <laughs> ok super ayca lolu su passé 20h pile donc donc diggante 16h 20h entre bi ñaatal. entrée euh, cinq francs 500 francs qu'est-ce que c'est 16h 20h. Khalé comme Mac. Khalé comme Mac si vous êtes à 16h bu la à 4h matin ngay ah bon. Quand dafa am beneen entrée à partir de 20h. à partir de 20h mooy euh, entrée concert bi. boobu entrée 2000 francs là. non kon man damay teel a faire fay

kermesse, concert, soirée, kermesse entrée Témer jusqu'à 20h. 20h, quand à partir de 20h, euh, 2000 francs. Ok. Donc c'est important. 19h, 20h, dal, on a la fête à Ouais. Au plus tard, 19h, dal, on a fête Parce que Rambé est serré. Voilà. Si on 20h, t'es ok c'est super donc gars tel réunion, gars 22h mais man je vous conseille de venir à 19h parce que moi, 19h je vais faire Barbie, def 2000 euh, francs super <laughs> c'est intéressant donc à partir de 19h euh, 2000 francs le concert 20h ba minuit concert bi si kanam 5 personnes léegi dama bëggoon xam dama bëggoon xam euh, si concert bi yan artistes qui fa nar bon concert bi première partie de 20h à 22h. dañuy am euh, nouveau euh, nouveau talent yi xam nga mooy jeune Dakar du ñu mën a dégg jeune Saint-Paul mais jeune Dakar yoo xamante ne moom dañ dugg ci milieu bi bëggu def seen tour ci kii parce que ñu kenn mais euh, liste la dañuy ubbi ñu njëkk a ñëw la ñuy jël. Ah, les premiers seront les bénéficiaires. Ok, est-ce qu'on peut avoir un numéro pour ces artistes qui sont à l'écoute de l'émission ñu bëgg participer aussi mun nañu am benn numéro pour artistes yooyu parce que am nañu ay artistes yoo xam ne car macha dañu am mbooloo dañuy ñëw indaale seen mbooloo ñëw presque foofu tasaare ko ñoom ñu ngi déglu. bon actuellement nii comme euh, sànq euh, sama frère nu mu ko doon waxee Bertrand dañuy ubbi xam nga kermesse simple kermesse bu mag la dañuy ubbi liste yi euh, deux mois avant. ama pour gars ñeu inscrire. Mm-hmm. léegi instant yi fo xolal ba mu tollé ay ba mu déssé deux semaines nii affaire yi dafa bouclé fu mu toll ni sax am nañ problème pour jël yeen artiste yi. ok kon bouclé ngeen ko ba paré mm-hmm. waaw à part euh, yeen yi ngeen ñu wara andi comme ni ngi koy tambu liggéey sax ané quoi. ok super fa de bo leen di ñëw da ngeen di andalé artiste yo xamanteni yooyu dañ koy sóoraale. Mm-hmm. voilà c'est ça. Ok, kon gagnons, Côte ko déggandoo l'entrée c'est à 2000 francs à partir de 19h bien sûr et 500 francs de 16h à 19h Pape Jang, il n'a laissé dormir, bien sûr à waa kër gi euh, n'est-ce pas alors les artistes rapidement nous ñëw artistes bon artistes il y a un comme euh, Bastion. Bastion ouais. am nañu euh, Akhlou Brick Bastoun men Bastion, waaye borom y a xam Akhlou Brick <laughs> Akhlou Brick waa Mbour dañuy jógee Mbour ñëw ba Dakar. waaw déggoo li la wax bi ñoom lañ ko ubbil. Mm-hmm. ak ñi ñuy àndal. ak kat taxaw bon ak euh, bi ñuy tëj ñu tëjaalee xam nga rek. yéen a ma gën a xam. Grand Yoff borom kër gi borom kër gi borom xéewal kon daal borom kër gi moo invité gars <laughs> borom kër gi moo parce que moom Grand Yoff la dëkk. bien si paroisse. te do paroisse am la. Mm-hmm. di fa jouer rôle bu important. foofu la jàngee mees moom par dimanche. Mm-hmm. fa est ce que dib dañ koy gis mes dimanche. si si fala don jangé mes. fala don waaw fala don jangé mes mais. avant muy don artiste. waaw mais xam nga tam boo suwee rek da ngay bëri mbolo waaw mais bëssi lak lan. PNJ ñu ngi dañ siiw mais n'empêche dañuy dem martyr chaque dimanche. bon mais des fois dañuy ñëw mes de ñëw mes. ok ok non pour man dafa nek artiste de bay paroisse sam quoi du jangé ti meesu dimanche dem benen paroisse. non parce que yeen ay jeune ngeen. dañ koy gis samedi wala dimanche. Mhm. wala du ngeen ko gis. non pour ñu gis ko problème là? ok. waaw mais semaine moom day ñëw ay 7 heures ah mais semaine bi lay ok. mais mais su week yi doo ok c'est important. père kon ku jour. voilà donc ñu koy remercier si loolu mu war dalal euh, samedi bi war a tëj concert bi. Mhm. à partir de zéro heure moom du ñu Guiss et puis juste après zéro heure lan mooy zéro heure à cinq heures du matin ah il y a ma gën a xam. parce que yéen rek la ñuy soirée tant que 5 h jotul gars yi du soirée yi ñuy dem yëpp 4 h 4 h et demi gars yi commencé lem mais Saint-Paul Grand Yoff tant que 5 h 00 jotul gars yi dafa mel le contrat la si public bi quoi mais nous mu demee noonu ambiance bi mooy c'est quoi qu'est-ce qui vous attire jusqu'à la dernière minute y a ñetti minute bi. ama jeune Saint-Paul yi pour ñu gis PNJ day jafe. Euh, année ba année. xam nga nga a gis PNJ ñëw. moment de retrouvaille la quoi pour gis PNG parce que doo gis PNG gaaw faut ñëw foofu tëgg ay soirée yoo xamante ne bokkul ak kermesse. Mais comme boog nag foofu noonu moo leen di téye. Mhm. ba 5 heures du matin boobu noonu des fois sax mun ren na dem ba 6 heures. parce que <laughs> affaire yu bëri yi xaar xam nga du du ak mhm. ok parce que chaque année rek ak lu bees li ñuy c'est vrai alors euh, samedi j'espère que euh, du mec demi-finale Sénégal parce que Sénégal day jouer sur mercredi Nous ngi ñaan euh, sais pas calendrier et tout est ce que yéen a à la coupe d'Afrique si jamais par exemple le Sénégal gagne le mercredi nous ne le Sénégal moo le football samedi est ce que pare ngeen pour may un écran géant fofu? bon Sénégal gagne, a que gagne. bon euh, c'est est déjà programmé.

avec Saint-Paul Grand tout est tout possible. est possible voilà. <laughs> du ma xaar kenn ma. <laughs> ok c'est super de minuit à 5 heures c'est la soirée discothèque Il y aura du tout hein. malax dafay am rap dafay am euh, funana zouk parce que que beaucoup ñëw am envie euh, te faire te faire plaisir hein. Il y aura du salsa il y aura du tout hein. discothèque internationale lañ wax kon du malak rek du kuduru rek du dancehall rek. Kizomba y aura du tout hein. ma El Maestro riba riba salsa Rosa. viernes Rosa kon yow ya ya ya war a eh, Kizomba bien hein. tu es d'accord ok super alors ça c'est le programme du vendredi du samedi qui vient de se terminer maintenant. On a entendu des rumeurs que ne de fait des vidéos va venir dimanche. Ma ne mais qu'est-ce qui se passe ma foog a affaire du vendredi samedi là. ñu dimanche am na un programme ma ne waaw Saint-Paul c'est des milliardaires ou bien des des pétroliers 400 000 <laughs> non donc innovation de taille nous ah, dimanche euh, ça commence de quelle heure à quelle heure après la messe. donc dimanche ça commence juste après la messe donc dimanche ça commence surtout avec euh, fermeture année pastorale Saint-Paul donc après messe midi le midi le ba ba quoi. Les Doudou Doudou fait des vidéos sera là-bas à Saint-Paul à partir de 17h donc c'est la grande innovation de Thaïs cette année mhm. Nous, avons dimanche pour pourquoi pas nous indi artiste pour permettre à yi nga de nous du qui du ñu du du ñu dib wala wala wala wala bastu wala samedi bi nous ñu artiste ben artiste Dorono dimanche pour nous faire bégal pour donc c'est la grande innovation de, de, cette année. les mamans, les enfants aussi. Vous avez songé à un humoriste aussi Bien sûr, bien, bien, sûr. On, on a changé à, à, à à un humoriste aussi. écoute, dimanche, quand Ah, voilà. <laughs> pour dimanche. Euh, oui, pour dimanche, il y aura du spectacle, il y aura du show. Après la messe, ça va démarrer à quelle heure Est-ce qu'il y aura un repas prévu pour les jeunes qui seront là-bas et tout Les derniers détails Voilà, c'est ça. Après la messe, il y aura euh, la Band de Grand Yoff mhm. qui vont prester kon asiko bi du ñëw samedi asiko bu neex bobu xumulon da daaw samedi asiko bi dimanche la ñuy. waa dimanche soof ngeen de da ngeen yàq suñu samedi nous <laughs> ñu gisoon leen samedi bi ba pare. ngeen non non non en fait samedi c'est c'est c'est déjà chargé et tout tu vois maintenant euh, dimanche il y aura euh, l'asiko bande de Grand Yoff autour euh, du déjeuner paroissial avec la famille euh, de Saint-Paul. Comme, comme nous nous proposons de la grillade de porc et de poulet à 4000 francs le ticket. 4000 francs mooy repas bi repas. ok madame ku bëgg euh, ceebu ginaar 4000 la ku bëgg yasambam 4000 4000 francs 4000 et accompagnant. accompagnant day ànd boisson wala cob bi la rek. cob bi la rek cob bi <laughs> soo boisson yaa koy lijjantil sa bop ok voilà c'est super. maintenant euh, dans l'après-midi nous aurons Doudou. à quelle heure. à partir de 17h30 voire 18h parce que. ça dépend oui c'est ça. Super. À partir de 18h, Doudou fait des vidéos, va venir faire son spectacle et tout. Ok, l'entrée est fixée à combien le dimanche Le dimanche, à 500 francs. 500 francs. J'ai omis quelque chose. Pour le dimanche, euh, le menu, il y a euh, l'entrée. On propose euh, des salades niçoises ou salades chinoises. Plat de résistance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mhm. poulet braisé ou grillade de porc, plus riz ou frites, ça dépend ou acheke ou aux légumes. Acheke, ou uh-huh. Il y aura comme <laughs> accompagnant <laughs> de la sauce moyo, sauce yassa ou sauce moutarde au choix. Dessert, fruits de la saison tey tey café ah. Le si quatre mille francs yi laa yenn lépp dimanche bu jarul muy togg ñu ñëw rek yenn si foofu <laughs> ah, non loolu moom war nga ko def nag ah jeex na pour le pour le pour le dimanche mhm. avant Doudou il y a Bouche Bée mhm, il y a Bouche Bée je l'ai omis aussi mhm. ok <laughs> alors c'est super hein donc euh, l'entrée est à 500 francs donc ni assisté merci ba pare ñoom ñëppay génn après ñu ne leen aja dagg leen seen téeméer xaw na koo de wala fait c'est une organisation. waa génn leen ngeen door a dagaat téeméer dina bizarre donc donc donc messe fu muy am ak euh, ak ak kermesse fu muy am ah bokkul oui la la messe dans la paroisse à Saint-Paul. paroisse Saint-Paul fële. waaw Saint-Paul waaw. léegi affaire bi mooy Yessène. affaire affaire bi mooy Yessène Thiandoum doxantu si. doxantu si noonu de xam nga soriwul. ah ok ok lépp lépp si grand pour man lépp foofu la quoi. Super. Donc, on a le programme du, vendredi, euh, le dîner 3500, jour J 4000, VIP 10 000. Samedi, c'est un concert qui démarre à 16h. L'entrée est fixée à 500 francs jusqu'à 19h. L'entrée sera fixée à 2000 francs, concert suivi de soirée. Le dimanche, l'entrée est fixée à 500 francs avec Doudou fait des vidéos. En grosso modo, c'est ça. Oui. V, S et D. Alors, chers auditeurs, vous venez d'entendre, bien sûr, le programme de la paroisse Saint-Paul de grand version 2019. Mm-hmm. Euh, j'espère que vous l'avez bien noté que vous serez au rendez-vous. Vous avez choisi la TFM, la King FM, les PNG pour vous accompagner. donc, euh, j'espère que tous ces organes de presse aussi seront de la maison parce que c'est une fête pour tout le monde, hein, ah n'est-ce pas mhm. euh, J, euh, Ziggy, et Ziggy, gentle bro, Ziggy. Ziggy. donc one love à lui allez rapidement on a un collègue qui a deux entrées hein, pour kermesse bi samedi 244 22 22 damay jël 5 auditeurs Les ñom et autres dañuy tann deux personnes rek may ñooñu entrer bien 77 244 22 22 vu que pour la canne le serveur bien sûr euh, pour la canne euh, ne marche pas donc euh, spécialement le 244 22 22 on va prendre 5 auditeurs rapidement pour leur dire un petit bonsoir j'y suis tu es prêt en attendant, je dis à l'auditeur euh, bonsoir rapidement. Allô Allô Oui Ça va Ça va très bien, mademoiselle. C'est comment le nom Binette. Binette, vous nous appelez d'où C'est le, c'est le d'amour de Chapadiri Allô Allô Allô Allô, Binette elle est partie, Binette, donc mention spéciale à elle. Allez, rapidement, euh, on va prendre un autre auditeur en ligne, J. Euh, s'il y a un auditeur disponible, on le dit bonsoir euh, rapidement au 244 22 22 ou bien le 310 90 99 les auditeurs à l'écoute de Pi et de J allez 5 on a eu Binette tout à l'heure il me reste que 4 hein. J on le dit bonsoir l'auditeur en ligne il est bon on dit allô oui, allô. Oui, bonsoir, mademoiselle, vous allez bien? Oui, ça va. non tout Rama. Rama fan nga ñuy wooyee ban dëkk ok Rama Yang en direct à Saint Paul Grand Yoff samedi concert oui am dama bëggoon nous wax ñu invité Rama. Euh, Bastion. ah you big ay waxee ko nii de ah kan ah kan oui ak Akidip ok ñu ngi lay wax bonne chance Rama d'accord tu fais dédicace à qui avant de raccrocher rapidement la mi png PNJ oui ak Rose samedi dina la jàngal Allez, bisous et bonne chance. Merci, on a entendu Binette, on a entendu Rama. Très rapidement, trois auditeurs, il me reste un au 77 244 22 22 pour vous permettre de gagner des tickets d'entrée pour le grand concert de ce samedi. Allez, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, c'est comment le nom I'm Dollar Gagewaay. I'm Dollar Gagewaay. Yeah, what's up, man? man nag trois ticket nga may jox trois. yee waa Gagewaay nag dañoo fuuy de. waaw yii da nga war faw ñu dugg grand yo. ok euh, t'inquiète mais pour loolu il faut nga jox ma réponse bu baax bi. Ah. Ah. c'est comment le nom d'abord répète le nom. c'est Amdala. Amdala ok Amdala yan artiste ñooy ñëw samedi ci concert bi. dib day ñëw waaw gas fondement bi dib ak kan dib axlu birik waaw waaw waaw dib dib axlu birik bastion dib axlu birik am dollar bu géej waay ñu ngi lay remercier kan ngay may dédicace déggo déggoo ma dib day fondement Ah, loolu neex na allez am et eh, tàccu leen am waay tàccu eh, leen am. jërëjëf Tassaro. Eh, mais ñu ngi lay bëggee am géej waay. jaajëf kontaan nañ ci yow frère. Alors merci à lui, euh, Binet, Rama et Am. Il me reste deux auditeurs, hein, rapidement, parce qu'il y a tellement d'auditeurs qui veulent entrer et, et, gagner des tickets. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.

ahlu birik naga ahlu birik ahlu naga ahlu birik waaw akan halo ahlu birik ahkan nga ne gitu. ahkan nga ne lan dund gis nga ne ok ok donc on te souhaite une bonne chance kan ngay may dédicace Yacine gitu. Aja kontan nañ si yow Yacine di ko remercier moom Yacine Binet Rama Am ak ah, Yacine aca le numéro 5 on dit bonsoir waa mais nam la soxna si kan as respecto wala waa ñu ngi si jàmm tur bi naka la ndey tuuti yow

waaw ñu nar a rek mu nar a ba zéro ah loolu neex na waaye Ndeye Tuuti loolu neex na waaye Ndeye Tuuti kan ngay may dédicace. non waa mi faa rek yaa ma gën xam. pour supporter les Lions demain. non bu baax sax barke yore merci beaucoup merci beaucoup à Ndeye Tuuti euh, di ko remercier allez bonsoir. Eh, bonsoir vous allez bien mes frères. waaw frère tur bi naka la grand. waaw ça c'est Mike. Mike, ça c'est le vendeur de chapelet aux martyrs de l'Ouganda. <laughs> Comment il va frère. Alors, euh, tu es paroissien au niveau des martyrs de l'Ouganda. Tu entends à la radio d'autres paroissiens d'une autre paroisse, bien sûr, sous le nom de Saint-Paul Grandioff. Déjà, ça te fait quoi, le fait de les entendre euh, parler en direct moi, ça me fait un grand plaisir parce que c'est paul il jàngee kat fils voilà c'est mon premier communion à mm-hmm. confirmation mais je suis man grand grand fa là, d'ailleurs mm-hmm. tu vois bon Martin moom fa laa defee samay scout def foo Coral, tout ça après continuer foo di jaay ay objets de piété tout ça donc là je jongle entre les deux paroisses Saint-Paul sama paroisse la marché de Luganda sama paroisse mais marché laay gën a fréquenté. mais gars yi dañ doon laajte ndax euh, samedi bi da ngay indi chapelet yi foofu jaay wala da ngay indi popcorn yi jaay wala da ngay ñëw pour jaay neem wala fataaya. voilà là je suis là-bas je serai là-bas en tant que presse presse pour le samedi et le dimanche. Euh, je les invite tout le monde à venir et je les invite surtout de venir à jeun. De venir à jeun parce qu'il y a tout pour les petits et pour les grands. Il y a des amuse bouche comme les pop-corn, les nems, les pizzas, les baba, papa, il y aura tout. En tout cas, je vous conseille de venir à jeun quoi. Bu kenn ñëw ndekki wala nga ñëw di añ. Mais faut. ban contrat nga signé dañuy am wala. waaw et ça sera vraiment des prix abordables quoi na gars ñëw à jeun suñu ñëwee xam nga contribuer xam nga pour la paroisse aussi contribuer aussi pour pour les prestataires. ok li nga jaay maanaam da nga koy may paroisse bi. non loolu loolu loolu loolu bon non c' pas gratuit moom ñoom xam nañ nu muy demee parce que xam nga instant bi commu euh, ñun ñu yor wàllum communication ñoo ne foofu mais y' a les côté côté finance c' est pas gratuit parce que nous on est là-bas en tant Euh, bon dañuy jox ay stand quoi mais stand yi dafa am nu mu demee bon c'est pas tout tout bon mais c'est pas gratuit ça aussi fii bàyyi ouais, bu ko faale ji dalay tooñ <laughs> bàyyi yooyu waaye xam nga ne c'est pas gratuit prestation sponsor et tout ça yow ñëpp xam nañ nu mu demee ok Mike en tout cas ça fait plaisir ñaari paroisse yi ban moo si dàq euh, copain seen côté mees hein? ban mees moo gën a xumb yan xale ñoo dàkk wëy mees bi et tout parce que euh, la petite chorale des martyrs ils sont adorables je sais pas nag Saint-Paul Grand Yoff euh, côté spectacle côté show scène chorale yi fan moo ëpp ambiance lay laajte comme que embrasser nga ñaari ñaari paroisse yëpp. waaw bon côté ambiance bon non Saint-Michel moom bon puisque fa laa jotoon nekk bon je dis euh, chapeau à Saint-Michel Saint-Michel moom ñoo mun moom instant bi moom. non Saint-Paul laa wax de waxuma Saint-Michel de yaa ngi perte réseau de sama. di féliciter waa Saint-Paul xam nga maa leen di féliciter parce que. programme genre programme bi mel nii moom bon man moom je ne te cache pas même cathédrale seen programme richewul nii quoi qu'on qu'on le dise ou pas mais. yaa copain en direct nga nekk ngay clash waa cathédrale. non non non simple simple cette année ils ont ils ont osé sincèrement ils ont osé déggee programme riche nii xam nga invité ak lu bëri. Mhm. di gis bastu. xam nga le dimanche encore xam nga nga nar encore un humoriste non vraiment ça c'est exceptionnel vraiment ils sont osé. man je me dis même comme ça, li nga c'est des pétroliers ou bien c'est des milliardaires mais vraiment ils ont osé te man xam nga sincèrement j'ai pris au bon Dieu xam nga qu'il y ait une réussite totale sincèrement que li ñu dugaloon vraiment xam nga yàlla nañ la quoi vraiment mais ça c'est osé quoi Respecte qu'est-ce que tu as envie de dire à Michael Boumartir L'ensemble, tout, à je les invite à venir assister à cette kermesse. J'invite tout le monde, nos frères musulmans, nos frères chrétiens, tout le monde, les vieux, les jeunes filles, tout le monde, sincèrement, à venir. parlant de jeunes filles, Yann Gel Nyogan Tang, you boy martyr ou la you Saint-Paul Geli, geli quoi côté geli. est ce que est ce que un peu le Grand est ce que Amna na ay xale quoi comme martyr. jëppal waaw xale Sénégal mom. xam nga Sénégal mom. xalé mom fi la ba, xalé ñi ñu ngi sëb foo dem amna xalé xale yi ñaaw rafet tout ça mais danaka jamono bi xalé yi ñaawatul quoi mais parce que jigéen mom so defaroo rek da ngay rafet quoi. da ngay rafet mom, surtout ma xal xale chrétien mom. y a de belles filles chrétiennes bon que je vois souvent dans les paroisses tout ça elles sont jolies charmantes et bien éduquées xam nga. tout ça quoi vraiment ça moom chapeau à eux quoi te vraiment suñu frères yi sax dañ koy wax quoi tu vois ils sont charmants bien éduqués foofu nga am gel non Saint-Paul wala waaw loolu la quoi mais man moom d'habitude ñun moom suñu xasee bu dugg si moom duñu tal ay affaire da jël kii lii la kii ñun moom dañuy nekk si joom bi xam nga nu mu demee yàgg ñu bëkkante <laughs> voilà <laughs> doo mën a fayeeku <laughs> oui mais vraiment chapeau et je prie je prie que tout le monde n'aille jël seen chapelet tout ça ñaan réussir à 100 vraiment Michael. Michael, on vous remercie et puis il faudra prier pour le Sénégal demain aussi. L'après-midi, on a match contre euh, les Béninois voilà, on a un match contre les Béninois, mais qu'on fasse attention. En ce moment, il n'y a pas de petite équipe. Mhm. Au Sénégal, nous avons aussi nous avons des prises. Nous avons des prises. Nous avons des temps, nous avons qualifié tout ça. Nous avons des ligues. Qui a fait le bar Nous avons des sous Parce que j'entends des histoires dire que bon, amna ñi nga xam dañuy défar mais pour défar bi ni so défaré di wax xam nga après amna ñu nekk ci souf dañuy yàq parce que dañuy bañoo nga défar après ñu ne yow yaa defar quoi donc xam nga na ñëpp booloo xam nga nekk benn xam nga jàppale équipe bi xam nga da bañ a wax quoi ñu def si suuf xam nga lu ñuy def xam nga ne ana fee xaw ma ñoom ni ñu koy defee ñoo xamaan ne nañ def rek te yàlla tax quoi xam nga parce que ndam bi soxla nañ ko quoi. en tout cas on vous remercie on te ah, souhaite de passer une très belle soirée Michael. Sénégal bu Sénégal bu léegi on dit que Sénégal est favori Sénégal est favori mais jusque là mënuñ mësuñu am coupe donc il est temps quoi et cette fois ci xam nga je pense que c'est une opportunité. Voilà, surtout que le pays organisateur, euh, bien sûr, a été éliminé, beaucoup de grosses peintures et tout, donc euh, on peut, on peut. C'est notre coupe, c'est notre coupe gars xam a donc di ko remercier encore une fois moom euh, Michael euh, mention spéciale à lui alors on peut pas prendre tous les auditeurs on peut pas prendre tous les Sénégalais qui nous appellent de partout le téléphone sonne euh, depuis tout à l'heure la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff de 1 à 6 on a pris 6 auditeurs malgré qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs qui nous appellent qui continuent à appeler les internautes on a vu beaucoup de messages alors, sur ce, euh, euh, mes, amis, euh, les, numéros magiques de 1 à 6. Déjà, Rose, de 1 à 6, ban numéro comme ça, attention, numéro tel à gagner pour le concert du samedi. Vas-y, choisis au hasard. le numéro 3. Le numéro 3, c'était Am. Hein. Am qui avait demandé 3 tickets. Félicitations à lui. Hein? l'homme de Donc, Am, félicitations à toi. Aïcha, Ziggy. Il y a un numéro de 1 à 6. Euh, numéro 4, j'espère que c'est la petite euh, qui est à Cité Labatfal. Ok, en tout cas, elle s'appelle Yacine. Hein. Je ne sais pas si c'est elle ou pas. Yacine, le tout de monde est numéro 4. Moi, je vais bi voilà Ok, donc Yacine, merci à toi. Tu as un ticket pour le grand concert. À ton arrivée, tu vas donner ton nom, bien sûr. Aïcha, donc euh, vu qu'il y, a, combien Il y a 5 personnes qui sont là, hein, si plateau. Donc euh, c'est une chance là. Hein. Donc demain, il y aura 5 numéros. Aïcha, vas-y, mon ami, choisis un numéro. Numéro 1 numéro 1, elle s'appelle Binette le bédamu de Chapoudiri. diri càpp diri suñu benn xarit la mais lafañ la moom Binette dafa wàccee boppam génne euh, sans complexe donc Binette am nga ben ticket waaye safar bi suy ñëw mom day jënd ticket Hein? bàyyi leen Yom. lu <laughs> euh, Aïcha respecte tout riba riba numéro 2 numéro 5 numéro 6 moo respecte tout ma 5. cinco cinco cinco <laughs>

le numéro 2 Momo et Rama oh là là mais pas xam ngeen God du def hasard parce que déjà Michael moom dafa am stand mom day leer ne kon le ticket donc vous avez offert à ces 5 personnes des tickets dont Binet Rama Am Yassine ak Ndey touti non Saint Paul Chapeau à vous, chapeau. Merci d'avoir euh, euh, offert à mes auditeurs euh, cinq 5 tickets dont Binet Rama Am Yassine ak Ndeye Touti ñi nga xamante amuñu chance gagner. Gagner gànnaayoo leen 2000 francs samedi assisté assister concert la soirée PNJ alors fu vous dégg ne PNJ ñu ngi fofu samedi xam leen ay le PNJ nek toute la journée toute la soirée muy samedi ñu ngi Yacine tiandum ak wa Saint-Paul de Grand Yoff de 16h à 5h du matin voilà jarul ngeen ñuy wo ku nous fofu di ngeen ñu gis hein. donc euh, voilà mon dernier mot le dernier mot à Ziggy vas-y. bon euh, je vous remercie euh, di remercier ñëpp ñu ñu àndal équipe bi euh les Maurice Auguste ak Paul Richard. Gaïli, liggéey si souf si suuf waaw xam nga rek gaay moom ñoom ñoo gérer yeneen fan yi quoi. Euh, di ne aussi euh, di rafetlu euh, kàddu yi bu fekkee nit ju nit motul dal waaw di rafetlu tam confiance bu communauté Grand yof yëpp am ba jiital ñu tey andi ñu fii nii ñu ñëw di leen représenter parce que boo xoolee Grand Yoff c'est pas huit personnes xam nga bëri nañu affaire yooyu noonu di rafetlu aussi participation dip en tant que

lu ñëpp di. parce que moom cachet moom da ngay laal cinq cent million un million cinq cent deux millions. si tey mu ñoo defal leen ko gratuit kon dal ngeen si de sanwaay. waxuñu la daal sax mais lu ñu bokk la ñun ñëpp moo tax tamit am nga dañ ciy wax ñu profité ci ama di ko gërëm di ko ñaanal tey lii mu def nii si simple yombul di ko ñaanal carrière am a yokk fii nii xam nga euh, lafal ko cat lafal ko lépp li nga xamante ne lu bon la ci ginnaawam. xam nga yàlla ak yéesu Mari euh, Yeesu ak Mariama mu sell bi xam nga gën a yokk ay grâce ci moom voilà en tant que surtout euh, euh, que paroisse ok oui vas-y di aussi di bi xam nga di ko ñaan tamit comme instant ni mu def noonu xam nga c'est pas facile mu ñëw dimanche bi xam nga ak communauté Saint-Paul bi pour mu mun a honorer tamit boppam foofu noonu même bu dekkee sax benn cinq minutes la bu gars yi gis bi parrain bi mooy dip xam ah, nga dip mooy parrain bi mooy parrain d'honneur bi

ak. c'est c'est c'est énorme après foo ñu tëgg benn match boo xam ne PNG Family contre waa Saint Paul. non loolu loolu lu xew. pare ngeen pour match de football boobu. loolu du xew. am ngeen équipe respecto lu muy football boobu man attaquant laa nag ni may gisee nii football rek lay def de. ah bon je marque. kon loolu loolu dina garaaw de. Ah léegi respecto pour cinq personnes yi nga xamante ne gagné nañ man ñooñu yow laa ko yow laa koy dénk quoi est ce que mën nga ma jox sa numéro comme ça binet ne la respecto je confirme Rama confirme. am confirme. Yassine, ak Ndeye Tuuti confirmé sa numéro rek laa soxla pour cinq yooyu. ma ne la confirmation la. jeex na jëlal 7-7 ma ne la 217. 217. 44. 5 de 1. 5 de 1. 51 la. 51. léegi répété ko mu gaaw léegi ma xool. ma 77 217 44 51. ok kon Binet Rama am Yassine Ndey Touti yéen un numéro bobu, message len ko mu enregistré ce numéro su ngeen ba si porte bi su ngeen ko messager dina génn récupérer len. Mhm. donc di len remercier wa Saint-Paul de Grand Yoff quel est le son de Bye Bye qu'on va vous offrir un dip de nous va vous faire plaisir alors comme que mooy parrain <laughs> Oui, Rose, qu'est-ce que tu voulais Bon, euh, dis, euh, excusez-vous pour euh, paroissien saint mhm. parce que cadre que Didier et que pour nous d'avoir compréhension, le temps nous est compté. Et que de parce que je sais que... sont à l'écoute. Voilà, c'est ça mais représente Tengelen, vous avez bien parlé uh-huh. et tout, donc ils seront compréhensifs. Ouais, c'est ça. Super, merci Rose, merci à tout le monde, hein, les gars. Euh, c'était un immense plaisir de partager, comme chaque année, hein, l'émission avec vous. Vous êtes euh, très respectueux, bien sûr. Tout ce que vous promettez, vous le faites, vos engagements et tout. Et puis il y a la sécurité aussi, ce que j'aime chez vous. Donc PNJ, Danignon, accès matériel et tout nous eh ben, on est assisté par euh, la sécurité ça je peux en témoigner par rapport à certains événements on te néglige ñu xol sa bagage taf taf donc félicitations pour cela aussi c'est un euh, volet sécurité Allez, c'est la fin de l'émission, mes auditeurs. On va se dire bye bye et se donner rendez-vous demain mercredi à 16h. Tout le monde devant vos écrans pour supporter non lions Oui, à votre réveil, n'ayez pas peur. Priez les catholiques. Oui, priez les musulmans. Oui, on en a besoin. Oui, parce qu'après l'entraînement, oui, c'est la prière hein. donc dañuy denk lépp yalla suñu borom affaire amul affaire de yengal boutel. non non amul lolu. amul no béninois yi dañu ay côté xon gëmuñu lolu parce que fekkon dañ fa ay dinañ jël coupe d'Afrique wala ñu jël coupe du monde kon gars encore une fois nañ bay di nax suñu bop ay xon yoy gëmuñu ko dañuy ñàkk liggéey wane ko ci terrain bi donc encore une fois ñu ñaanal suñu gaynde yi suñu gaynde yi football bi bien sûr ñu am nam ci beneen mun a demi-finale am dem demi-finale egg finale indi pot bi Sénégal jëm kanam donc c'est mon souhait bien sûr pour demain pour le Sénégal bien sûr comme ça, la fête sera extraordinaire aussi le vendredi, samedi, dimanche. Même si, bien sûr, avec ou sans la victoire, on le fera. Mais on souhaite que ça soit avec la victoire, bien sûr, pour que la fête soit beaucoup plus euh, extraordinaire. Ceci étant, on souhaite bonne soirée aux enfants à la jeunesse consciente, sans tabac, sans alcool, bien sûr. Euh, mention spéciale à toutes nos mamans qui nous ont écoutés attentivement, nos papas, tout le monde. C'était Pi, c'était dit, c'est du lundi au